nek ba tey jii waaye euh, c'est émotionnel dans la mesure que Aline Badara Cissé euh, nous a quitté waye nak il est toujours présent dans euh, chez nous et dans nos cœurs dafa nekkoon nit nga xamni ñun problème buñu amone si mom lañ ko def lepp luñ koy wax buñ ko doon wax dafa naan vous il faut pas me demander vous me juger parce que ñun ñoo bokkoon xex bi ñoo bokkon ki donc lepp lu mu am yéna ko mom donc lolu moy immunité si si nit c'était un homme humble

wax dëgg yàlla ko yàlla na ko suuf sedd yàlla na une sax ñu sax dañu am fi ñu nekk nii njort bu rafet que ne xolam jëmmam jëfam yëpp yàlla dina dinañu ko déggal yàlla na ko yàlla xare àjjana si barke Seydina Muhammad wallahi waaw mais man li ma ciy dolli mooy li major wax euh, Alioune Badara Cissé li ñuy njëkk gis ci moom mooy ak taalibe ak it bëgg président de la république ànd ak moom ba kenn àndul ak moom kon ñun mu def dara lu dul ñaanal ko e di ñaanal nag xaritam bi nga xam ne mooy président de la république te it wax dëgg yàlla fàttewul kenn président de la république ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla yéen bi yàlla na gën a woyof ci kawam te xam ni kat Alioune Badara Cissé moom nit la koo xam ne loo ci wax rek dafay des loo ci wax dafay des moo tax tey jii ma ni sécurité bi nga xam ne ñoom ñoo doon ànd ak ñoom démb te tey dikkul na ñëpp ñëw. sol seen tenue en tant que major mii nga xam tey yàlla dafa def dafa am xew bu mu doon bu mu demoon moo tax sax mu solo nii mais kon sol costume ñëw taxaw bokk ci bi ñëpp ngi ci biir ñoom Demba Sarr ñoom Youssou mbay ñëpp ngi ci biir Charles ñëpp ngi ci biir sécurité bi moo tax ñu dellu si waat démb àndaat ak ñoom suñu bët nag fu mu mës a xonqee wala ñu soxla dara dañuy woo ABC mu ubbil ni buntam lu ñu ko wax léegi midi balaa trois heures président yëg ko balaa 6 heures président réglé sunu kaa kon nag ñu ngi koy sant moom yàlla na ko yàlla yërëm te yéexunu fa mu nekk yal na ko fa yàlla defal xéewal goo xam ne yàlla na rëccu fi mu nekkoon ci àdduna di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal salaam di ñaanal président nag yàlla na ko yàlla defal jàmm ak salaam alhamdulilah jërëjëf. merci beaucoup voilà donc euh, beaucoup yi ñuy seetaan fi nga xamante ni euh, grand théâtre encore une fois ki nga xam ne mooy Badara Cissé ancien médiateur de la République nekkoon fii euh, ministre des Sénégalais de l'extérieur ministre des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur donc témoignage yop c'est la même chose nit ku baax Li woyof lii kenn wax mom la ñëpp wax donc dañuy enchaîner légui ni ma jox ki nga xamanteni moy mooy kan micro bi mu jël yenen invité ñu ñu nous continuer de ay témoignages voilà nous continuer ak ak ak ak euh, ma jël sama yeneen maman balaa ñuy ñuy jaar ci sant yàlla bu baax di julli ci sang-sang yi di ñaanal rek Aline Badara Cissé nekkoon ba dara nekkoon nit ku baax ñëpp ràññee woon ci gëm boppam nekk ku dëggu nekk ku jullite ndax àddina yàggul yàgg na ñu ngi koy ñaanal rek fa mu nekk yàlla na ko gënal fi mu jóge waaye senegal ñëpp àndandoo ne nit ku baax la woon kon am nañu yaakaar ci dem gi mu dem mu yeewoo ci aljaday fi daw yàlla na dajeek yonent bi sallallahu sallam maami Cherif Sidaati ñu ngi ko koy ñaanal rek yàlla yërëm ko xare ko aljanna fu mu jëm gënal ko fi mu jógee njaboot gi mu bàyyi ginnaaw yàlla teg leen loxo ci barke Seydina Mohamed jërëjëf merci. wallaahi maa

di sant yàlla di julli Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li ko wax nag ci Alioune Badara Cissé parce que mën naa wax tuuti ci moom mën naa wax bu baax itam ci moom parce que nit ku baax la woon jullit la woon aqan te di dëkkaale bu baax ma dëkk ak moom pendant des années ak jabaram soxnaam ñu nekk nit ñu baax ak njabootam macha allah di ko ñaanal fa mu tëdd ñaan na ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tëral ci wetam ci daraja nabi Moustapha Sala nit ku baax la woon am diine am lislaam nekk ci xol ñëpp nag wax dëgg yàlla yal ko yàlla xare àjjana fi doos fu mu jëm yal na ko gënal fi mu jógee yàlla teg loxoom si njabootam si si daraja nabi Moustapha sallallahu alayhi wa sallam di këram di firdaw si jërëjëf Voilà, donc euh, bataille ah, euh, Grand Théâtre National je pense que l'émotion bizarre de dafa il y a une na euh, nit ni tu sens vraiment que ce sont des personnes qui étaient très proches de lui très touchées par euh, cette perte mais surtout aussi très très éprouvées euh, nit euh, muy soxla wala wala wala sa nga ko forcément dafa metti mu nit ce n'est pas n'importe qui dans ce pays il a eu à occuper des postes de responsabilité dans l'arène politique aussi il avait des ambitions politiques donc forcément ce jour ne peut pas être un jour euh, sans euh, parce que très sincèrement li euh, nga xamante ñoy euh, ñooy ñooy téléspectateurs yi ñi sétane ku ci nekk ci ñeen xam ngeen kan moy Alioune Badara Cissé xëy nak xam bi ci biir lañ dul xam exactement ki mu doon ñi ko jege rek ñoo ñu mën wax moy kan waaye nak loolu moo ñu fi tax a ñëw recueillir ay témoignages partager ak yéen li nga xamanteni moy mooy avis ñi ko jege woon ngeen gëna mëna a xam kan moy Aline Badara Cissé donte nekkatu fi waaye am lu mu jot liggéey té loolu warut nul comme niñ koy waxé donc dañuy continuer rek euh, jël yenen témoignages jëlal leen cérémonie bi partager ak yéen cette journée encore une fois particulière qui tient à rendre hommage à monsieur Aline Badara Cissé merci. الفضل أجزل والمواهب أوسع xam ngeen ni maître Adil Badara Cissé ku baax ka dem na xaasha li majdika an tu'annita aasiyan الفضل أجزل والمواهب أوسع بذل قد وافيت بابك عالما أن التذلل عند بابك ينفع وليس لي عمل يا عملي سوى المحبة وتعذيم وسلام على نبي وعليه آه. أجمعين آه. سلام ربنا دائما مولى مالك نينا أتمم لنا نورنا واغفر جرا إمنا تقدي حوائجنا يا واسع الروح على نبي وعلي أجمعين waaw waaw salaama rabbina daiman ma mawda tegina yonen asibil alayya rida asitiriya muluni wa walidayya wa ashiyai khimal ashani ala nabi wa alayhi باي علي أجمعين آه. سلام ربنا دائما أنا صبي تبي أسبل علي رداء ستري شمولنا ووالدينا وأشياخنا الأشياخ على النبي وعليه أجمعين سلام ربنا دائما خليفة سمام نينا أسبل علي رداء ستري يشملني ووالدينا وأشياخ ما أشهدنا على نبي وعليه أجمعين سلام دينا دائما آمن سين اللخوتي نرجوك يا رب داي فيك كون خدمتنا بداة غير مزجيت لدى سلام نبي والي أجمعين سلام ربنا دائما عام نعم أنا صفيا يا ربي زلي على المحمود زيدنا وقبل جماعته وفينا ولا مالكنا على نبي وعلي وأجمعين آه، سلام ربي نعيم يا علي يا يونن يلا ويا ربي ربي سلي الله على خير البرية ترعى سر سر e ana ñu sopp yonent bi salaam ay rebina sunu baay ba na gisek yonen yàlla yaara bira bi seliyalla ala ruuxil bariyati turaay sirri sirri النبي وآله واو أجمعين آه. سلام ربي العالمين دائما من بود مالنين وكان يدرج في الأكفان ما هم صلى على البدر أفزع سنبلا على النبي وعليه يونن أجمعين سلام ربنا دائما خليفة بسمامنا صلوا على البدر أفزع سنبلا أمامنا صلوا على البدر أفزع سبيلا ومالكنا صلوا على البدر أفزع سبيلا أممي صلى على البدر أفزع سيدي الحاج مالكنا صلى على البدر أفزع سبيلا أممي جلنا ينن أفزع سبيلا صلوا على البدر أفزع سبيلا أممي صلوا على البدر أفزع سبيلا سيد الله خطي يوننا الحاج ألين بدر سيسي ñoo ngi ñaan sa mu tabal la aljana ci barke sayyidil umma alhaaji Badara Cissé ñoo ngi ñaan sa mu dugal la ilala barke loolu la ñuy ñaan alhaaji Alin Badara baax nga ñoo ngi ñaan sa borom mu tabal la aljana ci barke Seydina Alxaaji Alioune Badara Cissé ñoo ngi ñaan sa borom mu tabal la aljana barke yal na ko yàlla yërëm tabal ko aljana ci barke Seydina la barke yal na ko yàlla yërëm ci barke Seydina ko yal na ko yàlla jéggal tabal ko aljana ci barke Seydina tabal ko سلم على سيد خصت شفاعة ذوي الكبائر كي يعين من النخيل على النبي وعلى أجمعين سلام ربنا دائما خليفة من خديجة وعلي وابن حارسة ومن لدعوتي عيوس بالذو سلام على النبي وعلي آه، أجمعين سلام ربنا دائما بصاحبهم هنيئا لنا من شفاعة في غادي ينال رداء لكل عبد موقد على قطع في ذنب أو عن تعمد جرائرنا تمحى بجاي محمد إذا سفع المحبوب جاز المبخرج جو شكر ما أوليتني نعما جل صلاحك يا رحمن يا الله لا أحصين سنا عليك أنت كما ربي على النص قد أثنيت يا الله فاغفر لنا ولمن من بيننا نسب من جهة الدين أو في الدين يا الله سل على ساجد قبل الورى فعلا بسبعمائة عام من ربي الله اغفر لأمته وارحم بأمته واستر لها واذبرا ربي الله اللهم صل على سيدنا محمد آمين الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم آمين وعلى آلي حق قدري ومقدار العظيم آمين. بارك مكة بارك مدينة آمين. بارك فاس بارك تواوان بارك شيخ الحاج مالك بارك شيخ الخليفة yàlla na ko yàlla jottale sunu wajur alxaaji Alioune Badara Cissé képp ku yàlla yàlla faj sa aajo Hein, on continue cette cérémonie officielle d'hommage à Alioune Badara J'ai avec moi un monsieur. Malik Ndiaye. Oui. Alors, comment vous pouvez euh, nous décrire euh, Alioune Badara ou comment vous le connaissez ah, C'est un homme que j'ai connu quand on était ensemble dans le cabinet du Premier ministre Macky Sall à l'époque. Et donc, euh, il a été son, conseiller spécial. Et c'est un homme euh, que j'ai pratiqué, qui, qui n'avait pas la langue de bois, un homme pieux, euh, responsable et qui avait un langage de vérité euh, parce qu'il n'avait pas été formaté dans le modèle de, la, la, facilité. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup impressionné euh, pour sa bonne maîtrise de la langue française, du Wolof, de l'anglais et même de l'espagnol. Et c'est quelqu'un qui nous a beaucoup aussi aidé dans sa manière de penser, qui était un mix du modèle anglophone et francophone et donc euh, qui était arrivé au sein de notre euh, cabinet à l'époque et avec euh, une autre culture et qui nous a permis de faire un bon saut en avant dans la mise en œuvre des projets et programmes de l'État du Sénégal et qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup soutenu le Premier ministre à l'époque. Je me souviens bien dans la formulation de la lettre de politique sectorielle que le Premier ministre à l'époque, Macky Sall, avait prononcée. Il avait joué un rôle déterminant dans la formulation de cette euh, déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale, parce qu'il était au cœur de la formulation, parce qu'il savait euh, ce que voulait le Premier ministre de l'époque, Macky et comment le traduire en des phrases très simples et très précises euh, qui ont été très utiles à l'époque. C'est vraiment un témoignage très riche. On voit là tout le, professionnalisme hein, de ce monsieur qui nous a laissé. Aujourd'hui, quels enseignements on peut tirer des conseils qu'il a laissés de son parcours pour rendre le Sénégal meilleur tout simplement D'abord le courage, le courage d'avoir ses opinions, ses idées et de les exprimer et surtout euh, d'être toujours constant euh, dans ses positions. Et ça, je pense que euh, avec tout ce qui se passe aujourd'hui comme dynamique de mobilité dans les différentes euh, dynamique euh, politique, sociale et économique qui se, qui se passe dans notre pays, il est important de garder une ligne de conduite et des valeurs qui sous-tendent cette ligne de conduite-là. C'est cela que j'ai appris de cet homme et ça nous a permis vraiment de, euh, de comprendre que dans la vie, il faut que, même si on vous réveille à 2h du matin, qu'on vous dise que c'est tel monsieur qui a fait telle chose, que vous ne soyez pas surpris de cela. Et ça, c'est important. Euh, cette constance dans la réflexion, cette constance dans les positions stratégiques et politiques. Merci beaucoup, M. Maringay, pour ce passage. Bonne continuation. Voilà, on poursuit euh, au Grand Théâtre cette cérémonie officielle euh, d'hommage hein, avec Alune Alioune Badara Là, avec ce monsieur, on vient d'apprendre que ABC était aussi polyglotte. Il parlait aussi bien le français que le wolof, l'anglais ou encore l'espagnol. Vous pouvez voir là tout le bagage intellectuel de ce monsieur. Ne quittez pas dans un instant, on va revenir avec d'autres personnes, d'autres témoignages tout au plus intéressants. particulière où nous tentons du mieux que nous pouvons de rendre hommage à monsieur Alun Badara Sissé, qui était un homme politique qui s'est pas mal distingué dans l'arène politique avec des fonctions de haute responsabilité. Alors, comme vous le savez, depuis ce matin, nous sommes là et nous essayons tant bien que mal de recueillir des témoignages des personnes qui l'ont connu de près ou de loin, des personnes qui l'ont fréquenté, afin de pouvoir euh, mettre à jour, à lumière, euh, qui était vraiment cet homme assez spécial, Monsieur Alun Badara Sissé. Alors, monsieur, Bonjour et merci d'avoir accepté de, nous rejoindre. Ah, bonjour euh, madame, euh, merci aussi pour euh, l'interview. moi c'est Ibrahima Khalilullah Mboj. Je suis venu aujourd'hui pour rendre un vibrant hommage à un grand homme, un homme de valeur et d'éthique, un homme de principe qu'on n'a pas eu l'occasion de suivre ou bien de fréquenter physiquement, mais qu'on suivait de très loin et qu'on recueillait tout le temps, c'est dire euh, surtout sur l'éthique, surtout sur les principes, surtout sur les valeurs fondamentales qui forment la République sénégalaise. Et aujourd'hui, 5 décembre 2021, nous avons jugé nécessaire de répondre à l'invitation euh, du comité hommage à Aline Badara Sissé, mais par l'intermédiaire d'un ami, d'un proche, collaborateur, d'un ami aussi d'un mentor qui est Pape Djibril Fall, un journaliste à la TFM consultant en communication. Oui, triste, et, mais quand même beaucoup plus de fierté parce que aussi euh, pour nous, le Sénégal, les jeunes Sénégalais, euh, les femmes sénégalaises, le peuple sénégalais doit rendre obligatoirement un hommage à cet homme. Et on a constaté qu'ils ont répondu à l'appel, qu'ils ont répondu à l'invitation pour rendre un vibrant hommage à Maître Aline Badra Sissé. Et alors ça, c'est un sentiment de fierté, mais on aimerait quand même lui compter parmi nous parce qu'il nous servait de référence, qu'il nous servait de modèle euh, au Sénégal comme dans tout le monde entier, mais de modèles pour le combat, les challenges du futur, surtout pour nos jeunes qui porteront le flambeau, qui aujourd'hui avons l'obligation de continuer sa mission qui n'était rien d'autre que de prôner le Sénégalais pour le Sénégal et pour prôner aussi l'Africain pour l'Afrique et de travailler pour les valeurs fondamentales et la préservation de ces valeurs-là. Merci beaucoup. Merci madame, merci c'est un message assez fort. Euh, tantôt, je vous l'ai dit en, commençant que M. Alun Badara Sissi est un monsieur particulier, mais aussi très proche de la jeunesse sénégalaise. Alors, ce message lancé par ce jeune euh, vient tout simplement confirmer nos dires, confirmer nos propos pour dire tout simplement qu'il était très proche de la jeunesse et que ses messages, son combat, son leadership, sa communication était à l'image de la jeunesse sénégalaise, à l'image de l'Afrique, à l'image euh, aujourd'hui d'une nouvelle type de politique, d'une nouvelle type de, jeunes, d'une nouvelle conception de la politique dans le monde. Alors voilà, nous allons continuer avec vous. Après une petite pause, nous allons bien sûr recevoir d'autres personnes ici qui pourraient témoigner. Alors il a dit, il n'a pas eu la chance de fréquenter ou l'opportunité ou l'occasion de fréquenter M. Alun ici en personne, mais de loin, à travers ses idées, de loin à travers ses propos, de loin à travers... Euh, euh, ses, conseils, il a pu en tout cas en tirer pas mal de leçons et je vous assure qu'il n'est pas le seul. Alors voilà, messieurs, dames, nous sommes encore une fois au Grand Théâtre en direct euh, ici depuis le Grand Théâtre, la télévision Challenge New Media pour partager avec vous cette journée de de, oh, comment pourrais-je le dire, une journée remplie d'émotions, une journée remplie de, messages, une journée vraiment remplie de souvenirs et de témoignages à l'endroit de Maître Alun Badara ancien médiateur de la République du Sénégal. À tout à l'heure. man saki ya Umaru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

kenn ku ci nekk si turam ak santam di leen gërëm bu baax ci teewaay bi déplacement bi ngeen def ngir ñëw bokk ak ñun bokk ak yéen parce que kenn ku ci nekk boppam la ko defal bés bu màgg bi nga xamante ni moo ñu dajale tey ci Grand Théâtre muy bésu delloo njukkal rendre hommage à un digne fils du Sénégal, à un digne fils de la République, à un grand Africain, un grand humaniste, Moui maître Alioune Badre Sissé. Nous avons di au fur et à mesure inshallah, nous kenn ku ci que dinañ au théâtre, on poursuit cette cérémonie officielle euh, d'hommage à Alioune Badara Sissé. J'ai avec moi. Euh, le professeur Elhaj Ibrahim Diop. Mhm. C'était un frère. Et on était proches. Je m'en vais vous lire les, les échanges qu'on a eus euh, 4 à 6 semaines avant qu'il ne nous quitte. Euh, il avait Parler à l'occasion des troubles qu'il y avait au mois de mars. Et son discours était poignant et je m'étais adressé à lui en ces termes-là. Je, lui, je lui dis, fraternelle amitié, fierté légitime de sentir ta présence, même quand tu ne dis rien, et ton altruisme généreux quand résonne solennelle la voix véridique de l'enfant de Nar, l'enfant du Sénégal. ABC, l'Africain, et non moins Sénégal, Sénégalais et citoyen du monde. Que Dieu éclaire ta voix, te protège et bénisse ta famille. Ton frère te réitère son soutien. Il me répondit ceci. Salam Grambi un immense plaisir de te lire et accueillir tes mots en encouragement. Merci de nous tracer une mission et une voie depuis de très longues années. Un seul projet te ressemblait, Inch'Allah, quand je serai grand, que Dieu continue de te garder. Et je lui répondis encore ceci le même jour, c'était vers le crépuscule. Ô oh, mon grand, tu es déjà grand et même vieux au sens saint-lusien du terme. Tous les vieux se ressemblent. Ils ont en commun la sagesse. Duma Moubarak, c'était un vendredi. Il me répondit encore, Duma Moubarak, imbattable grandi Et je ne me suis pas arrêté, je lui dis, merci le sage. Reçois en cadeau la sourate 103

soxna su am Pastef muy soxna Rabi kan Diallo di coordonnatrice comité bi def ci liggéey bu am solo and ci ak ñimu ci andalon yépp wane ci njàmbarte bu mat sëkk moom la ñuy introduire mu daal di yëkkati ay kàddu dalal leen gërëm leen donc soxna Rabi kan Diallo su fekkee pare na ñu déglu son mot de bienvenue et de remerciement à l'endroit de tous ceux et celles qui ont voulu faire le déplacement. Que Dieu l'accueille dans son paradis céleste. Merci à vous, professeur, et bonne continuation. Nous voilà. Très chers invités, en vos rangs, grades et qualités, je vous salue qu'il me soit permis de m'adresser à chacun et chacune d'entre vous pour vous souhaiter la chaleureuse bienvenue à l'occasion de cette cérémonie dédiée à Maître Alun Badar Sissé. Veuillez Allah subhanahu wa ta'ala l'avoir fait instants, nous aurons euh, Doudouad hmm, du PDS qui va venir effectivement partager son témoignage avec nous. Il coïncide avec le centième jour du rappel à Allah subhanahu wa ta'ala. bien. Voilà, nous sommes ici à la cérémonie officielle de ABC, comme tout le monde l'appelait affectueusement. On aimerait entendre votre témoignage, vos anecdotes. Comment avez-vous connu cet homme Écoutez, il, euh, il, serait assez fastidieux euh, de vouloir euh, parler de, du cheminement que nous avons eu avec Alune ABC. C'est un homme d'une intelligence extraordinaire, un bon musulman, un bon pratiquant, un bon maurite. Et c'est quelqu'un que j'ai approché d'abord en politique. Nous avons partagé des moments au Parti démocratique sénégalais, et depuis, toutes ces interventions étaient teintées de poésie, de lyrisme et parfois d'intelligence pédagogique. Je voudrais simplement ici revenir sur trois événements. Le plus lointain, c'est lors de cette conférence organisée par les sociétés d'État, le personnel des sociétés d'État, que présidait le président Abdoulaye secrétaire général du PDS. Il fit une intervention pour dire qu'au Sénégal, le budget de la République, c'était ressources, moins dépenses, égale perte. Alors, euh, nous nous sommes retrouvés à d'autres occasions euh, qui faisaient de lui un homme de la parole c'est lors de l'organisation du village de votre télévision, la CNM, la télévision 100% digitale, pendant le ramadan où Alun Badr Sissé a été l'invité de votre concert et de Valérie. Il a tenu à la jeunesse sénégalaise, aux musulmans, au Mourides, au à tout le public, des recommandations extrêmement importantes et intéressantes que l'on gardera toujours à vie. Son dernier message, je pense qu'il est le message le plus audible. Et aujourd'hui, peut-être, je souhaite qu'il sera le plus compris. C'est l'appel lancé après les événements de mars. Euh, c'est aussi retentissant que le dernier sermon, je ne veux pas faire de la comparaison du prophète à son dernier pèlerinage. Il a tracé des voies et des solutions pour rendre ce pays heureux. Mais il a souligné aussi en rouge les grands dangers qui guettent notre pays et que Dieu nous préserve mais aujourd'hui, je pense que nous nous dirigeons vers cet abîme. Il est important encore que l'on se souvienne qu'avec les événements de mars 2021, feu à Alun Badr Sissé a fait un appel solennel à la classe politique, aux citoyens, aux Sénégalais en général, pour qu'on puisse maintenir ce pays dans la stabilité. Voilà les quelques souvenirs, en tout cas qui resteront gravés dans ma mémoire. Alors, Monsieur Wade, vous dites que vous pensez qu'on se dirige vers cet abîme. Aujourd'hui, comment on peut transposer la sagesse, les conseils, les enseignements politiques, mais aussi sociaux de ABC afin de rehausser le climat sociopolitique sénégalais La seule oreille qui doit être attentive à ces déclarations d'Aline Badal c'est je le dis sans embâche et avec toute la responsabilité qui s'y est, c'est le président de la République Macky C'est à lui seul aujourd'hui, en dehors de toutes les tumultes dans toute sa quiétude au palais de la République la nuit, face à l'océan Atlantique qui s'ouvre avec ses bruissements sur la mer, de pouvoir réécouter Alun Badara Sissé, qui par ailleurs et parmi les géniteurs de la paire, qu'il n'a pas quitté, mais avec qui il a eu quelques petits problèmes, mais il a su conserver encore le lien umbilical qui, le lie à ce parti. Euh, il a été dans les, dans les mêmes lignes tracées. Et cet appel, ce dernier appel, cette dernière prise de parole de l'homme de la parole Aline Badara Sissé, qui s'est fait à l'occasion l'avocat du peuple, est à réécouter. Et monsieur le Président de la République, sachez réécouter votre ami Aline Badara Sissé. Merci beaucoup pour ce vibrant hommage, Président. Voilà, on va euh, poursuivre. Vous venez d'écouter le témoignage euh, de monsieur Doudouad, qui a partagé ses expériences, ses passages avec euh, ABC. On va passer tout de suite à d'autres témoignages, encore plus durant le long de cette cérémonie, pour que vous puissiez découvrir en profondeur l'homme qui était ABC. Dans quelques instants, merci. Mais également inspirer ceux et celles qui aspirent à tenir les rênes de l'État, car il avait fait de l'éthique son étendard. Le 17 juillet 2021, lui, l'homme politique par excellence, disait dans son bureau de médiateur qu'il n'y a pas d'état de droit sans éthique. Les mots sont lâchés. Euh, madame le député euh, Mamdiarafam Rafam donne Jigen elle se distingue parmi tant d'autres Nous avons honneur d'interviewer interviewer donc euh, honorable tey ce sentiment bi nga Grand Théâtre waaw di am sentiment de fierté ndax euh, tay ki ñi rendre hommage nit ku màgg la nit ku yaatu la nit ku baax la sama góor la sama càmmiñ la euh, ndeysaan nit koo xamante ne moom moo ma tuddee don comme ni ma koy waxee ndax daf ma ne yow tu es un don du ciel ndax euh, li ngay wax yow sax xamoo ni noonu noonu lay jëriñee nit ñi donc récemment bu ma mujjee gis ak moom bari na ay seede parce qu'on était ensemble avec beaucoup de journalistes vraiment euh, xam nga ci éloquence am ci élégance am ci nit ku baaxam rek la ma xoolee ba ni ma euh, nga porter le flambeau du parti démocratique sénégalais tudd jigéen ñu bëri ñu jaar ci parti démocratique sénégalais méngale ma ak ñoom ba méngale ma ci ak sama yaay Awa donc je pense que ce ñuy màggal tey di Alioune Badara Cissé di rendre hommage lii jar na tax ñëpp bàyyi seen lépp ñëw teew téwol aline Badara Cissé mais au Sénégal parce que bi dem ngi yobale titre médiateur de la République mom non seulement buñ ko ko joxul won élevé ko un président de la République nommé ko ko mom ci boppam rek médiateur le de sa personne de sa personne de son personnage de sa personnalité de sa grandeur de son humilité de son intellectualisme nga xamante ne kenn dootu ko werante donc ça c'est aline Badara Cissé ñuy wax njabootam ak euh, soxnaam su baax bi nga xamante ne tey euh, mun naa ne ma def sax invité particulière yàlla na ko yàlla xare aljana soxnaam su baax si yàlla na ko fi yàlla yàggal mu uuf njaboot gi ba ci kanam. xanaa wax ni ñaar yëpp mën naa ànd te doomu animosité

moo gën metti opposition ci opposition bi moi je pense que Sénégal ben, bopp la kenn war ko mën a xar xar ñaar ñëpp war nañu ànd bokk ndey bokk baay gëmante bëggante soppante ndax Alioune Badara Cissé en a parfaitement montré le chemin. merci beaucoup merci à vous. merci voilà donc euh, nous avons woon ak honorable député Mam Diarra Fam nekk jigéen boo xam ne arène politique bi elle a su s'imposer donc mu avons tey journée euh, pour rendre hommage à Alun Badara Cissé donc on va continuer avec euh, des des étudiants des jeunes parce qu'il faut le dire M. Alune Badara Cissé était vraiment une une une oreille très prêtes à écouter ñi nga moi ni jeunes jeunesse donc je vais les inviter à me rejoindre donc euh, voilà ñu ñëw euh, c'est ici c'est au Grand Théâtre ils vont me dire un peu quels sont aujourd'hui leurs sentiments leurs ressentis quels sont vraiment euh, la raison de leur présence bien évidemment c'est de participer à cette journée où on essaie de rendre hommage à monsieur Alun Badara alors je vais d'abord vous demander de vous présenter avant de me dire ce que vous ressentez aujourd'hui euh, merci beaucoup. Tout d'abord, bien le bonjour. Euh, je réponds du nom d'Abdul Hamnian, euh, étant un étudiant de l'ISM et étant ici aujourd'hui pour représenter cette école avec mes charmants camarades. Donc, comme vous le savez très bien, aujourd'hui, c'est un très grand jour car nous rendons hommage à un très grand monsieur du nom de Maître Alun Badr Donc, incarné, Maître Alun Badr Sissé était un homme multidimensionnel. Et il n'a cessé de comprendre la jeunesse, il n'a cessé d'assister à la jeunesse et d'encourager cette même jeunesse qui aujourd'hui est présente ici afin de le rendre hommage. Nous nous souvenons tous de son, discours mémorable lors du 7 mars, de la journée du 7 mars. Et il ne faut pas oublier que Maître Alun Badr fait partie aujourd'hui des grandes personnalités qui ont fondé même la paix Mais lorsque le moment de taper le point sur la table était arrivé, il a été l'un des premiers acteurs à faire cela. Et cela prouve qu'aujourd'hui, qu'il aujourd'hui répond de son nom de médiateur de la République. C'est une référence, mais également c'est une icône pour toute la jeunesse au-delà de la nation sénégalaise. Mhm. D'accord, donc euh, je pense même que chaque jeune a sa propre conscience. Cependant, je pourrais juste dire de manière très amicale de prendre cet homme comme référence. Au-delà de la politesse, du savoir-vivre, de l'élégance, de la courtoisie. Donc nous jeunes essayons de pouvoir, d'essayer de, essayons de, prendre cela comme exemple afin de, le mettre en, œuvre chaque jour et ne pas carrément euh, suivre certaines mouvances. Gardons notre dignité, gardons notre courtoisie, gardons notre humanisme et afin que le puisse afin que le pays puisse prospérer dans des bases très solides, dans des bases très courtoises. Et voilà, c'est le développement. Merci beaucoup. Voilà, donc euh, il a parlé au nom de... والصلاة والسلام على سيدنا ولنا محمد وآله وصحبه وخديمه وأمته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بك جلدي بك bokki بك ريومي خريتي alwin badre Cissé ak soppe ak wëlëre ñi ngi leen di nuyu ci turu sëriñ Muntaxa Mbakke al am li taaifatil murid ayadahu allah wa nasarahu yal na ko yàlla yagal te degeural ko di leen nuyu ci turu mboolem yoonu murid wépp di nuyu ci turu sëriñ cheikh mbake mi nga xamne moy mooy ni kër serigne Abdul khadir di leen nuyu ci turu Serigne Moustapha Mbakke mi nga xam ne moo doonoon jëwriñu Alioune Badji Cissé buntam ci kër Serigne Abdou Khadir ñu ngi nuyu bokk yi fi taw yëpp di tàmbalee nuyoo bi ci ñi nga xam ne ñoo waral bis bii ñi nga xam ne ñoo taxawal bis bii ngir di ci fàttaliku ak di ci ndokkeel. sunu mbokk moomu di Alioune Badara Cissé ñu leen di sant bu baax a baax ci seen taxawaay bii ngeen def waa yépp ñu ngi koy rafetlu bu baax di ko ànd ak yéen bu baax a baax a baax ñëpp bu mënoon teew daan teew si bari na ñu teew fii ñoo xam ne boo dikkee fii laa leen fekk ñoo xam ne ñoo bokk nekk Sëriñ Abdou Khadir ñoo xam ne néew néew nañ ci jataay bii ñu ngi ci biir fii Touba Touba kon nag ñu leen di sant bu baax di nuyu bu baax soxna Neene ak njabootu Aliou Badara gépp di leen massawu coono di leen xamal ne waa Kër Sëñ Abdou Khadre gépp ñi nga ànd ak ñoom ci lii leen dal di ko bokk ak ñoom Aliou Badara nag doom la woon ci kër Sëriñ Abdou Khadir di fab taalibe di fab soppe di fab wëllëre yàgg fa lool ñu xam ko ba muy jàng di def vacance bu jot day ñëw Touba def vacance yépp di fa jàng alxuraan am na fi ñu nekk fii ci jataay bi ñoo xam ne wax na ne ma ñu fi te ñom la la jangal jang ci ñom alxuraan mu ñor ko lol kër gépp xam ko sëñ bu xadir ko lol de ko seeral pastéefam noonu la wéyee ba ni jang ma noppé maa ngi fàttaliku bi mu ba ba nek avocat kéro bam mu ba ci rob ba mahanama da ko jël def ci saak indi ko sëñ bu xadir ne da bëgg bala ma koo sol nga gis ko ñaanti ma sol ko ci sa kanam loolu ci sunu kanam la woon kon noonu la meloon ci kër ga ràññi ko fa lool ci pastéefam ràññi fa lool ci taalibeem ràññi ko fa lool ci bëgg Sëriñ Tuuba waaye mel noonu ci yoonu murid yépp nag kër yépp boo demee da ngay jàkk ne Aliou Badara fa la dëkk ndax pastéefam ak bëgg Sëriñ Tuubaam ak bëgg réew mi doonoon ku jàmbaare lool ci wàllu taalibe mu ñoroon ko lool sëñ bi ñoroon ko lool mu doon nit ku màgg nag ku am dayo xam-xam bi la waaye ba ni Aliou man xamoon ñun muy jàng ak bi mu nekkee ministre ak bi mu wàccee nekkatul ministre ñun xamewuñ ko benn melo la amoon saa bu ñëwee Touba moom gone yaag jigéen ñaag ñëpp nam doon jaxasoog ñoom ba muy jàng noonu la meloog ñoom amul benn changement ci moom doon nit ku gëm yàlla koo xam ne bari na ay tolof tolof waaye kenn mësu ko mësu ñaaw kenn mësu koo xamal dara ku gëm yàlla la woon te doyloo ko te yàlla dafa wax ne man yatawakkal ala llaahi fa huwa xasbu ku wakiirlu woon la lu ko dal lu ne moon gëm ne yàllaa ko ko teg waaye du ko ta du ko jàmbat du ko tawat kenn du ko xam ci moom sax ndax ak gëm yàllaam ak taalibeem ak bàyyee boppam sëriñ bi muy koo xam ne pertement la bu wér ci réew mi ndax ku ne xam na ne ni nu ko waroon a jariñoo jariñoo wuñ ko ko ci ci xam-xamam ak tolluwaayam ak expérience kon mu doon pertement bu rëy ci Sénégal ko amoon dayalo ci ak doylu Aliou kenn mënu ko xam xam dara ci moom lu ko man di daal lu metti metti kenn du ko xam ci moom ndax gëm yàllaam bu ngeen di waxtaanee lu ko wax ne mën la bàyyi mu jàll rek sëñ bi daa gën noonu la daa doxe bëgg gëm bëggoon sëriñ bi maa ngi fàttali ko bis bi ñu ko namee ministère des affaires étrangères ci guddi gi la ma woo ne ma sëñ Moustapha dafa génn waaye suba sa kër laay yendu si fa laay añ see ndax bala maa gis kenn bala maa def lenn damay gis njabootu sëñ bu xaadir guddi googee ñu ko demee suba ga bët sa suba sama kër la yenn daa dem ci barab ba siyaare ni bala maa def dara ci liggéey moom ci sëriñ bi lay ñëw ak njabootu sëriñ bi kon foofu la nekkoon ci Pastef maa ngi fàttaliku sam gàmmu gi ma mujj gi mujj gi sama gàmmu gi ko mujj ay 4 heures du matin mu génn kër sëriñ Moustapha jaar ci man fu ñuy gàmm ni nuyu ma siyaare ma ma ne ko Aliou di mag lay ndokkeel ndax dégg naa fan yi addi yaa ngi Tuubaa da bëgg fonk dëkk bi lool mu ne waaw mu ne ma sëñ bi man dama bëgg suufu Tuubaa si miin ma balañ ma fay denc dama bëgg suufu Tuubaa si miin ma balañ ma fay denc lii la ma wax karo kon nag ku amoon gëm-gëm la ku amoon pas-pas la malgré xat-xat yi jaar yoo xam ne ñu ñi dëndoo moom xam nañ ko ay mosu ñaw mursee wax lu ñaaw itam nag donte nag nit la koo xam ne lim gëm moom lay wax moom néew na ci politiciens yi ku mel ne moom ndax li ëpp li ci ëpp ci politik politiciens sénégalais seen waxtaanu biir néeg du bokk ak woo biti Aliou nag li muy wax ci biir néeg moom lay wax ci biti lim gëm rek lay wax ba loolu xëy na moo ko defal ay jafe-jafe ci ci aw aw doxinam waaye teewul nag moom noonu la gëmoon noonu la doon doxe lim gëm daal moom lay wax moom lay def kon nag nit ku amoon solo la koo xam ne bokk na ci ñi nga xam ne réew bi perte nañ ko ñun ko waroon jaroo jariñoo jëriñoowuñ ko waaye nag noonu la àdduna yi doxe àdduna moom am na benn waykatu arab bu ko wax ne ne àdduna boko beugé bo ci beugé noppalu da ngay mune ne laysa maa yaxwi fata min asmihi la wala ma fata yawman bil kasal nit ak dogong ak pas-pas lutax mu am la mu bëgg waaye nit tayeel itam téewul mu am li mu bëgg ndax ne adna watruk dunya fa min xaadaatiha tuxfilu l ali wa tuxli man maanaam adduna itam bokk na ci aadaam day fekk ku kawe mu wàcc ko fekk ku suufe mu yëkkati ko noonu la adduna doxe ndax bari nañ koo xam ne ku fekk koo xam ne dafa xamul dara yor lu jeex waaye nga fekk ku xam-xam xam-xam lool te du mën a am dara noonu la adduna doxee fekk ku jàmbaare lool nangoo test si te du em du am lu mu bëgg fekk ko am yambar moom muy lam bëgg lépp mu koy am noonu la àdduna yi doxe waaye ku ne xam na ne Aliou pas-pasam ak dëggoom ak xam-xamam ak njàmbaareem ak mën a wax li mu bëgg a wax nit ñi xam ko yàlla mayoon na ko ci lool communication nga xam ne lim li mu wax moom bu fa jógee kenn na lu mu bëggoon a wax te yooyu yëpp yuy tax nit di am la nga bëgg ci am réew la bokk kon nag mooy mooy yooyu ñi nga xam ne yi taxoon na war naa tax nit di am lim bëgg lépp yàlla defoon na ko ci moom kon nag bu fekkee am na ay tol tax tolof tolof dañuy gëm ne daa gën ci moom rek ci moom it noonu noonu la ko gisee woon kenn mësu gis muy jàmbat mbaa muy wax lu ko naqari ci kenn jamono yu ne moom mi sant yàlla nee na da dama daa wax ne fii maa ngi mën a ñëw Touba di siyaare sama sëriñ si dara jotuma lu ma ñàkk mën naa ko muñ wax na ko tey kon nag nit ku baax la woon nit ku am solo la woon roy téef la woon koo xam ne ku ñëpp war a roy la intellectuel bu mag la woon boo xam ne wet goo ko wet goo ngeen masa wax rek daan la ci wax loo xam ne si yow xamu ko woon ci dayoom kon nag ñi ngi leen di ndokkeel bu baax yéen ñi nga xam ne taxawal ngeen bis bii sëriñ Moustapha nee na mi ngi leen di sant bu baax moo bëggoon a ñëwal boppam ndax lépp lu ñuy defal Aliou bari Cissé moom moo war a ñëw teew ndax xam na ne bu fi sëñ Abdou Khadir newoon mooy yénnee ndaw ku fi teew ndax digganteem ak moom ndax doomam la ko jàppe woon soo ko jàppee ab taalibeem kon nag ñu ngi leen ci ndokkeel bu baax a baax di leen sant bu baax a baax di nga xam ne lii ngeen def daal yoonu murid yëpp ngeen ko defal waaye réew mi yëpp ngeen ko defal ndax ku ne xam na ne Aliou Ba moom ñëpp ko bëgg ginnaaw bi mu fi jógee boo déggee seere yi ko nit ñi seere nga xam ne ñëpp amoon ci moom yéene kon nag yàlla na ko Serigne Touba bi mu yaakaaroon teeru fee mu nekk te yóbbu ko ci àddina àjjana yi gën a kawe ca njaboot gii mu fi bàyyi itam. sunu boroom mi nga xam ne ku mu teg loxo ci yow doo doo soxlaal kenn dara yàlla na teg ci ñoom loxo ci barkeb Serigne Touba ba li nga xam ne yéene woon na ko doom yi mu fa bàyyi ñu àggaleel ko ko ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu jërëjëf sëriñ Sidi ibnu Cheikh Abdoul Khadir Mbacké kàddu yi moom jàpp naa ne mënul woon a ñàkk mu nekk kàddu yi seede yoo xamante ni tënk na li nga xamante ni moom mooy dund maître Alioune Badara Cissé wa ma shahidna illa bi ma alimna nit ki lu mu xam rek lay seede te sëñ Sidi li mu wax nii tey lu mu dund la ak maître Alioune Badara Cissé keroog bi ñuy dem di rencontrer sëriñ Moustapha bu sëñ Abdou Khadr dafa am jëmm ju ñu fekk ci jotaay bi foofu mu wax ñu ne ñu bi maître daan jóge Saint-Louis di ñëw fii daf daan bàyyi këram yu mucc ayib néegam yu mucc ayib ci Saint-Louis walla ci université waaye bu ñëwee ñun lay bokkandool benn néegu ñax loolu je pense que ne dafay dafa noonu la dundee ba keroog euh, sunu borom di ko moom ñu ñaan yàlla mu xare ko aljana di gërëm bu baax nag koo xamante ni tamit liggéey bi bi ñu ko tàmbalee daf ñu ci gunge ci aspect yépp taxawuñu ci di ñu si ñaanal muy soxna Néné di soxnaam mu nekk koo xamante ni jigéen bu jàmbaare ñun ñi nga xamante ni ñoo nekkoon ci comité bi amul benn jamono booy toog ak moom temps bi mu doon ñu may ñu ñëw toog ak moom boo ñëwee toog ak moom doo jotaay bi du jeex mukk te jàngoo ci ay valeur yu dëppoo lool ak valeur yi nga xamante ni moo taxoon ñu bëgg maître Alioune Badara Cissé et je pense que ne loolu mooy nekk transition bi pour ñu jox nag parole euh, ki nga xamante ni doomu maître Alioune Badara Cissé la di Aminata Cissé moom tamit mu ñëw yëkk ay kàddu ci wéyjur bi mu doonoon ci moom waaye nekkoon ku ko jege lool tamit di gërëm bu baax kon Aminata la ñuy recevoir waaye tey salle bi dafa doy waar lool. c'est le Sénégal en miniature opposition comme pouvoir toutes les institutions de la République les autorités religieuses coutumières politiques. politique nous, ñoo série de témoignages donc ñuy recevoir maître Aminata moom tante Lika Ndaw Boudé, dee ngi ci ki bi mën na assistance bi mën na yéeg gungé len moy représenter soxna si nga xamanteni mom mënul ñew ndax liggéey ba mu nekk mu motax Bonjour à tous et merci d'être venus. Cela fait 100 jours que mon papa, ami pour les uns, frère pour les autres et père pour la plupart d'entre vous, est parti. Pas un seul instant, ma maman, mes frères et moi, nous nous sommes sentis seuls. Votre soutien, votre réconfort, votre présence rassurante ont contribué à alléger notre peine, notre douleur. Je convoite de Dieu qui lui réserve une place de choix dans le meilleur des paradis, avec notre frère Abdoulaye Nenetissé, qui nous a quittés à la fleur de l'âge il y a à peine deux ans, aux côtés de son vénéré guide, Khadim Rasoul, cher Ahmed Bamba. Mon père, en plus d'être aimant, savait faire découvrir à chacun de ses interlocuteurs le potentiel qui sommeillait en lui et qui pouvait le transformer qualitativement. Il avait pour le développement de ce pays fait le pari de la jeunesse et votre présence aujourd'hui montre qu'il a été entendu et très bien entendu. Son exemple de dignité et de courage dans son combat politique, jalonné de trahison, de calomnie et de remerciement doit nous servir de viatique pour la vie. Mon père était une ampoule qui réchauffait. Il nous apprenait à transformer une lueur en torche pour allumer ce grand brasier d'optimisme auquel il rêvait pour la jeunesse. Nous sommes tous orphelins de ABC, vous encore plus que nous, parce qu'il vous avez choisi pour l'accompagner dans son combat pour la justice, la liberté, la défense des droits et surtout l'éthique qu'il portait fièrement en bandoulière. I am extremely grateful that I have you as my dad. Don't think for a second that your hard work as a parent has gone unnoticed. You gave me more than I can ever give back. I can only say that I appreciate your time, effort, and commitment. Thank you, Dad. You are a true example of what it means to be a good person. I learned to treat people with kindness and compassion because of you. All I have to do is ask myself, what will my dad do? And I know the right path to take. For all the time that you've gone above and beyond to support us, you deserve to be celebrated today and forever. Papa, je sais que tu es là, comme toujours, jamais bien loin.

maître Alioune Badara Cissé ak ñi nga xamante ni moom mooy njabootu Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul waaye nekkoon Alioune Badara Cissé boo xamante ni wax naa ko léegi boo gisee salle bi ni mu demee di xam ne ñépp ko bokkoon muy boo jëlee turux yi nekk ci réew mi yépp muy confrères yi yépp tey jii ñépp représenté nañ kenn ku ci nekk su la waxee digganteem ak moom da nga moom rek la seqaloon le clergé très bien représenté ñu seeti leen am seen bénédiction aussi bi ñu koy ñoom tamit dafay mel ni euh, ñoom la ko defal ñuy recevoir nag euh, kii nga xamante ni moom moo ci topp ci témoignage yi xam nañ ne kenn ku ci nekk mën ngaa wax fii ba suba ci maître Alioune Badara Cissé ku seq ak moom euh, di nga gis ne nit ku ku doy waar la woon ku bëgg xam-xam la woon ku bëgg lu baax la woon yàlla xam na ko donc loolu moo tax euh, dañuy ñaan rek xam naa ne témoignage yéene yi bëri na waaye ñu gàttal ko ndax dafa am benn panel de haut niveau boo xam tam dañ ko bëgg waxtaane fii ay borom xam-xam yu mag ci réew mi ràññeeku ci seen domaine nar a ñëw waxtaan ci éthique en politique maanaam nan la ñu mën a def bay bokk euh, langue politique gi di xëccoo ngir bëgg a jëriñ askan bi te boole ci yar boole ci teggin boole ci worma loolu maître Alioune Badara Cissé daf ko dund moo tax nag on ba faire du maître Alioune Badara Cissé loolu moo tax panel bi tey ci loolu lay jëm

da nga naan loolu maa ko waroon def wala man ngeen koy defal maître Mbaye vous avez la parole Merci, Monsieur le présentateur. Mesdames, Messieurs les participants à cette cérémonie, le bâtonnier de l'Ordre des avocats, les membres du Conseil de l'Ordre et tous les avocats du Sénégal, par ma voix, voudrais vous remercier, remercier plus précisément le Comité national d'organisation à cet hommage qui a bien voulu nous associer à ce grand événement qui restera dans les annales de l'histoire. Maître Papalay Ndiaye, bâtonnier en exercice, aurait voulu être là pour tout ce que Maître Alun Badra a représenté pour le Sénégal, pour le barreau, mais aussi pour ses relations personnelles avec lui. Mais puisque nous sommes là, c'est comme s'il était là, c'est le devoir qu'il a appelé aussi en dehors du Sénégal. Moi, personnellement, j'ai prêté le serment de l'avocat le 24 février 1989 avec Maître Alune Badara Sissé j'ai eu le privilège d'être son promotionnaire et nous avons vécu ensemble de bons moments dans l'exercice de notre profession. Parler de Alun que le barreau du Sénégal, c'était sa première famille. Pour chaque avocat, Alun avait un petit nom. Il était l'ami de tous et son amour pour le métier d'avocat, pour l'ordre des avocats et pour chaque avocat était sans commune mesure. En 2004, il a été appelé à des fonctions qui étaient incompatibles avec l'exercice de la fonction d'avocat. Dans des cas de ce genre, chaque avocat dans cette situation demande au Conseil de l'ordre son omission pour pouvoir lui permettre d'exercer ses nouvelles fonctions jusqu'à son retour à la profession. À cette occasion, je vais vous donner lecture des mots que Alune avait adressés au bâtonnier d'alors. Il faut préciser que c'était le 8 juillet 2004. Il venait d'être nommé premier conseiller spécial du premier ministre d'alors, devenu par la suite président de la République. Alun Badra disait ceci Nous, avocats, du fait de nos activités transversales, de notre esprit de liberté et de notre hauteur de vue, constituons un réservoir immense de ressources et de capacités duquel les institutions dans tous les pays du monde se sont senties obligées de venir puiser à chaque fois que de besoin. Mon ambition sera d'être un échantillon de chacun d'entre vous et un digne représentant de mon ordre. Je pars orphelin de ma seule famille naturelle et que j'ai hâte de retrouver avec l'espoir que dans l'intérim, individuellement et en tant qu'ordre, vous continuerez à m'associer à tout ce qui vous touche, de près ou de loin. Il se disait orphelin parce qu'il quittait momentanément, mais par la force des choses, c'est nous, avocats, qui sommes aujourd'hui orphelins à la suite de sa disparition. Voilà quelqu'un donc qui disait du barreau qu'il constituait sa seule famille naturelle. Vous pouvez donc à partir de ce moment imaginer le chagrin qui est le nôtre lorsque nous avons appris la mort brutale de l'un d'entre nous, de, de l'un des meilleurs d'entre nous qu'Allah subhanahu wa par l'intercession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'accueillir au paradis le plus céleste. Ça, c'était l'avocat. L'homme proprement dit, je ne parlerai même pas de l'homme politique. Des voix plus autorisées que moi le feront. Mais Alun Badra, personnellement, était d'une dimension extraordinaire. Grand par la taille, mais grand aussi par l'esprit, par l'amour de son peuple, par l'amour de l'humain. C'est celui-là dont on est en train de se remémorer et je sais que son souvenir restera vivace dans l'esprit de tous les Sénégalais, dans l'esprit de tous les hommes et puis de paix partout où ils seront dans ce monde. Alors aujourd'hui, les amis, les parents, les collègues, tout le monde voudra parler il ne sera pas question de monopoliser la parole. Voilà juste quelques mots que j'avais souhaité dire pour remercier l'assistance, remercier les organisateurs qui nous ont associés à la cérémonie et réitérer les, prières pour qu'Allah lui, euh, lui réserve une place de choix au paradis. Merci. C'est bon. Ça, c'était pour moi. Merci beaucoup à Maître Mbaïsen, merci au barreau qui a été aussi très bien représenté. Euh, maître Alun a été avocat avant l'heure, il est devenu avocat et il est resté avocat. Et son dernier discours, c'était pour défendre le peuple sénégalais, c'était pour défendre les institutions euh, sénégalaises, c'était aussi pour défendre la jeunesse sénégalaise. Euh, maître maître Alioune Badara c'est tamit processus de socialisation dafa à ak université ak les étudiants mourides dans un premier temps ensuite sont tarhiya gis nga len ñom tamit biñu Ils di ak dañ euh, mu fay euh, fa lu bari tamit journée culturelle ñu def euh, King Fat Palace maître Alioune ba Cissé def na fa discours boo xamante ni tamit bokk na ci discours yu bu mag ci yu mu def maanaam discours bu mag la woon tamit euh, waa Hizbut Tarqiyyah ak ki leen représenté ñu ñëw ñoom tamit daal di yëkkati ay kàddu bokk ko ak euh, mbooloo bi ñoom tamit bi ñu demee dañu leen ko wax dañ ne ñoom ñoo ko waroon a def waaye ñoom tamit ñun lañ koy defal di gërëm bu baax di sant kilifa yi nga xamante ni teew nañu fii ay ministre de la république ay euh, président d'institution ñoo ngi fi teew

ak ak ak héritage bi nga xamante tamit dañu koy assumer pleinement ndax encore une fois maître Alioune Badara Cissé ñëpp ñoko bokkon bokkoon ñoko ñoo ñuy profito tamit di jàlle bu baakha a baax le monde sportif ak le peuple sénégalais ki nga xamanteni mom moy mooy Lamine Diack wuy ju sunu borom subhanahu wa taala ñaan yalla mu dolli ko yërmande mu nek bismillah serigne bi asalaamualeykum asalaamualeykum wa rahmatullah ñoo ngi nuyu tey siyaar mbooloo mi fi teew di ci jiital suñ Sidi Mbàkke mi fi suñ Tubaa ci suñu biir di nuyu itam mbooloo mbokk yi fi teew ci wàllu diine ak ci niñ ko lime léegi ak mbokki boppam yi ak xaritam yi ak am di jàmm xam naa wax sax dina jafe waande suñu diggante ak Aliou euh, day jaadu ci ñu participer bu baax a baax ci jataay bi euh, kon bi nga xamee ni mën nañ mbir mi dañ ko yëgal euh, comité scientifique bu daara Hizbut Tarqiyyah waajal benn discours bu gàtt boo xam ni participation lay doon ci suñu diggante ak Aliou ndax

En théâtre, dans cette cérémonie officielle d'hommage à Alioune Badara Sissé, on va recueillir encore un énième témoignage sur le parcours de ce monsieur. Bonjour monsieur, comment allez-vous Bonjour. Je m'appelle Tcherno Seydounourou et je suis le coordonnateur du mouvement des, du mouvement euh, des enseignants républicains de Dakar. Euh, du parti présidentiel. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui par rapport à ABC comme tout le monde l'appelait affectueusement Comment vous l'avez connu de loin ou de près ABC, euh, si on, on, essaie de parler de lui, ce sera quelque chose d'impossible, hein, parce qu'on l'a dit tout à l'heure à l'intérieur. C'était un homme d'une dimension vraiment extraordinaire, multi, multisectorielle, multiculturelle. Vraiment, donc c'est quelqu'un quand même qui a su nous insuffler cet amour de cette politique, de cette politique à faire autrement. Donc euh, nous sommes ses enfants, nous sommes, euh, disons, il nous a allaités, n'est-ce pas, de cette sève qui nous permet aujourd'hui vraiment d'entrevoir l'avenir sous, sous, de bons auspices. Moi, j'étais un ami personnel à lui. Il m'appelait Tcherno. Fièrement, il m'appelait Tcherno. Donc, euh, on s'est connus dans en 2007-2008, lorsque nous étions dans l'opposition. Donc, euh, on était tout le temps au siège et il me recevait pratiquement tous les jours au niveau de son bureau. Donc, j'ai partagé avec lui des moments vraiment très, très, très forts. Et je me rappelle en 2011 que lorsque nous euh, organisions le, euh, comment dirais-je, euh, on avait organisé un, conseil national mhm. des enseignants républicains du Sénégal. Donc c'était le modérateur. Et les photos, malheureusement, j'aurais pu vous les montrer. C'est des souvenirs quand même que j'ai gardés dans un coin de ma mémoire. Et aujourd'hui, c'est avec fierté que je viens ici aujourd'hui m'associer à cette initiative qui est une initiative très noble. nous ne l'oublierons jamais. Euh, parce qu'il a eu à faire quelque chose ici. Et après sa mort même, je pense que nous avons découvert, disons, un peu la profondeur de, et la dimension même de, la, personne qui vraiment allait au-delà même de nos frontières. Donc Aline Badar Sissé, c'est euh, ad vitam aeternum. Ad vitam donc euh, qu'il vive, il vivra. Il est toujours dans nos cœurs, il est toujours en nous, il est toujours devant nous. Il est, bon, parce que c'est son esprit qui est là. Euh, c'est ces actes qui sont là. Et tout ça, ça parle de lui. Euh, et aujourd'hui, nous sommes les précurseurs de, cette, euh, colossale œuvre. nous espérons que cela nous profitera d'abord, mais cela profitera aussi à la génération future. Merci beaucoup, Monsieur Tierno, pour ce vibrant hommage et bonne continuation. Merci beaucoup à vous. Ok, au revoir. Je vais vous donner mon, numéro, s'il vous À l'approche des examens, il se dans un groupe à Angor pour faire ses révisions et il sortait toujours majeur de sa classe assurément il était un surdué kon li mu daan toog ci daara ji de ëppoon sax lu mu daan jàngi waaye bu examen jegee rek mu làqatu ji ngor une semaine bu ñëwee jiitu ci kanam kooku yàlla defaloon sa riche carrière politique et professionnelle n'a aucunement altéré sa conviction mouride sincère après sa licence en anglais à l'Université de Dakar, il a entrepris un long périple vers les universités européennes et américaines pour revenir quelques années après avec une valise pleine de maîtrise. Il en avait plus de 8 dans divers domaines. Il a régulièrement maintenu le contact avec le Daïre euh, par des correspondances, des cartes postales et même des dons-pieds. Il profitait de ses brefs séjours de vacances pour rendre visite à ses frères talibés. Il fréquentait le mouvement Mouri à l'étranger et formait même des daïres avec ses compatriotes pour sauvegarder sa foi de Mouri. À son retour au Sénégal, son riche CV a impressionné le président Wade qui n'a pas hésité à le contacter pour l'enrôler dans son parti et dans son gouvernement. Malgré ses grandes responsabilités dans les partis politiques, dans les différents gouvernements et même étant médiateur de la République, il n'a jamais changé ses numéros de téléphone, il n'a jamais fermé ses portes, euh, les portes de sa maison et de son bureau. Il continuait à fréquenter ses frères talibés et assister socialement, les assister socialement et financièrement. En mourant humble, il répondait spontanément aux salutations de ses disciples avec Sors Sujot, Madame Salutation Mourit, faisant même fi des contraintes protocolaires. Sur un banc talibé, il était sax pour nuyu su malgré ko malgré contraintes protocolaires de à ses débuts au barreau il avait formé un daïre de jeunes étudiants et avocats et avait pour objectif de défendre gratuitement leurs frères musulmans et les citoyens dans le besoin. Il répondait par sa présence physique et par des apports financiers aux sollicitations et invitations à l'occasion des cérémonies de Magal, de Gamou et de Chant à Touba et dans toutes les familles religieuses. sa maison ne désemplissait pas pendant les Magal à Touba et à Saint-Louis lors des deux rakas. Les courriels ne cessaient de déclamer des chassides de Saint Touba en ces occasions. La lecture du Coran et panégyrique euh, se faisait sans arrêt. Aujourd'hui, tout le monde a encore à l'esprit sa brillante prestation au King Fat lors des grandes cérémonies du des journées culturelles Cheikh Amadou Bamba organisées par Hizbut Tarkia en juillet 2016. Sa communication avait pour thème le procès de Cheikh Amadou Bamba devant le conseil privé du 5 septembre 1895, un crime contre l'humanité. Au terme de son développement très pertinent, il a abouti à cette conclusion. Je cite, Rien de tout cela ne fut un procès, mais plutôt un immense crime contre l'humanité, avec la lettre, avec, avant la lettre, compris par les autorités coloniales, en voulant empêcher le meilleur d'entre eux nous d'atteindre en, plus, en, plus grand nombre d'entre nous. Sa fibre mourit. et son attachement à Serigne Touba le pousserait à terminer par ces mots. Je cite La parfaite symbiose que Serigne Touba, chez Ahmed Bamba, a opérée entre notre identité négro-africaine et l'islam, l'érection du travail en tant que culte rédempteur, la richesse fréquente du savoir, la bonne tenue, la civilité et l'urbanité, la générosité et l'hospitalité, le commandement d'une communauté de plusieurs millions d'hommes et de femmes éparpillés à travers le monde par un seul homme et de sa voix, seule voix appelle <coughs> audible la foi en Dieu et de son prophète Mohammed sont autant de legs que nous avons l'occasion de perpétuer. Je retiens mon cursier pour me résumer je dirais tout simplement qu'Alim Batara Sissé est un, fervent mouride qui était préoccupé par l'acquisition des valeurs culturelles de base de l'islam de façon générale. Je vous remercie. jërëjëf euh, Cheikh Ahmadou Bamba Samb moom aussi euh, dafa am parcours bu mu am ak compagnonnage bu yàgg boo xamante ni am na ko ak euh, kii di maître Alioune badre Cissé jërëjëf ci kàddu yu rafet yooyu ñu jox kaddu gi ministre conseiller Youssou Ndour moom tamit mu yëkkati ay kaddu témoignage bokk ko ak mbooloo bi monsieur le ministre vous avez la parole bi ma ci waxtaan ak moom aussi ci turu comité bi daf ci wane taxawaay bu am solo.

màggal gi ñuy màggal ku màgg kii ci ñun ñëpp kilifa gi doon wax léegi wax na ko foo làmb rekk danga fa daj Alioune Badara kon nag loolu lépp nga xamee ni que moom la ko yàlla mayoon yàlla nañ ko continuer di incarner képp koo xame ni que seqoon nga ak moom ci réew mi ak ci bitim réew la nga xamé ni sa digënté ak mom mang la ko ci doon yok nga gorgolu ci bu baax nit ku baax nak li rek lay am kenn du la du sa xam-xam du len waye la nga jëf mo fi dess kon nak limu jëf mo wane li yépp man de lu gatt la ci wax ba mu nuyoo famille moom kenn kese lii euh, sama baat bi di ñàkk solo lool moom kenn ku mësa a fekkee bu may téléphoné walla ma koy téléphoné moom laay woyal mësuma ko wax aloo way kese laa ko daan tontoo ci téléphone di ko répondre kon nag kooku xam ngeen ni sore woon na lool ci man dina conseiller bu mag a mag a mag a mag pour réew mi yépp fu mu toog xam-xam lay jëlee ci moom jëlee ko ci yow yedd jëlee ci moom jëmee ko ci yow kon Alioune Badara suñ koy defal lii képp koo xam ne teewoo fi rek sa xel ak sa xol mi ngi ci moom kon nag maa ngi leen di gërëm di leen sant di wax initiative bi lu rafet la waaye lu ko nit defal rek defal nañu lu ko ëpp jërë ngeen jëf

Euh, sëñ Beng bu fekkee ne yaa ngi ci jotaay bi bismillah di gërëmaat bu baax ñi nga xamante ni ñoo ngi doog ak si bokk ak ñun euh, li nga xamante ni moom mooy ndaje mi kenn ku ci nekk muy góor ak jigéen mag ak ndaw ñi nga xamante ni yépp euh,

ñu doon ñaan bis bu mel di ñaan lépp luñ fi ñaan yàlla na ko suñu borom nangul di wax ni tey ñun nga xam ne ñun ñoo dëkk ndar am nañu contente bu mag ci lii nga xam ni moom la Sénégal gépp di defal doomu Sénégal bu mag bi muy maître alim Badara di wax ni tey ndar gi ma jóge olof njaay dafa ne bu ne nit baax na war nañu seede ne est mbokk yaa ko wax waaye bala may jëm ci loolu damay nuyu bu baax sëñ siidi nga xam ne tey bu ma la nuyoo nuyu naa jotaay bi yépp waaye di wax ni kii nga xam ne moo doon moo waral bis bii di maître Alioune Badara ñun ñi nga xam tey ñun ñooy géwalu juddam dëkk biir ndar doon communicateur traditionnel ànd na nag moom te nit ku baax la woon nit ku bëggoon ay mbokkam ku ci mel na tey délégation bi ma ànd ak waa ndar ñu ngi fi toog ku ci mel na alaaji màggat jaañ mu ngi ci jotaay bi toog te ñoo jóge ndar ku ci mel na jaajaan njaay di xaritam ñu koy wax l'enfant mi ngi ci ginnaaw mi ngi toog waaye ku ci mel ne Amadou Gueye mu baax mi di xaritam nga xam ni kenn la woon ci moom mi ngi toog waaye ku ci mel ne Omar Ndiaye ak ajaratu ka nga xam ni tey mooy doomu ndeyam mi ngi ne toog di suñu jigéen ku ci mel ne Ndiaye Khady mi ngi toog waaye di remercier kenn koo xam ni bëgg naa ñun ñëpp ñu delloo ko njëkkal kooku mooy maam Moussa Diagne nga xam ne moom mooy ndijaayam jërëjëf alaaji mamuse waye ku ci melna yaayam jika jur maître mënul bon ndax fi mu juddoo ku fa juddo diina mo lay ñor ak l'islam ndax mi ngi dëkk quartier bu ñuy wax gednar fa la juddo fa la defé terangam yépp yaayam tudd ajartu yumaane gay ajartu yumaane gay ajaa xadija bi géy moom la ñuy wooyee yaayam judd na fu baax di doomu ndar ndar piir lu mu am delloo na ko biir ndar 33 quartiers yi ci ndar gépp bala may ñëw ci dakaar mooy ñun nga xam ne ñoo dëkk ndar luy 33 quartiers yi ci dëkk biir dëkk bi ndar lu fa war ci teraanga def na ko mi ngi ci jumaa yi mu ngi ci jàkka yi mi ngi ci këru diine yi mi ngi ci néew gi doole yi te lu mu am bokk nag ak i mbokkam mbokki ndeyam ak mbokki baayam waaye nag di ko delloo njukkal di ko ñaanal yàlla fi mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jëm ndar kontaan nanu ci lii ngeen defal sunu doom jii di maître Alioune Badara Cissé yàlla nanu yàlla dolli jàmm te ñaanal ko fi mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jóge jërë ngeen jëf jërëjëf sëriñ Mbeng kàddu yi mënu si woon a ñàkk xawma ndax euh, comité bi jox nañ la nga xewlu ou pas euh, di ko gërëm bu baax di gërëm wandar bu baax a baax ñoom tamit seen taxawaay ak euh, déplacement bi fan yi rek bi grève bu yi amee bi transporteur yi yaakaar naa jiixi jaxa bu mag a mag amoon na ci waaye xam naa ne syndicat yi góorgóorlu nañ waaye comité bi it ñaan na ngir grève bi daal di jeex donc ñu daal di jox kàddu tamit keneen koo xamante nii Euh, ku jëflante ak maître Alioune Badara Cissé la nekk un grand panafricaniste euh, di taxawal Afrique bu baax baax ñu bokkon ay valeurs partagées yu am solo ak maître muy euh, DJ Awadi ñu jox ko mom tamit mu yëkëti quelques mots euh dal di koy bokk ak assistance bi. Merci Pape Djibril. Euh, je suis très honoré d'être là. J'aurais préféré ne pas être là. Mais ce témoignage, il faut aussi nous par rapport à ce grand monsieur. Quand je dis grand, je pèse mes mots. Damokoham, il était dans l'opposition. On était dans un mouvement, pas d'opposition, mais d'activistes. Moi, en il nous écoutait. À force de nous écouter, on est devenus amis, malgré la différence d'âge, malgré des parcours différents, malgré des religions différentes. Au moment où certains oublient que le Sénégal est pluriculturel, ils m'écoutait moi, le rappeur. Ils m'écoutaient, moi, le catholique. Ils m'écoutait moi, d'un père béninois, d'une mère caberdienne il m'écoutait moi, le Sénégalais. Il m'écoutait à tel point que la veille où ils ont pris le pouvoir, je l'ai invité à l'université Cheikh Diop et je lui dis grand, qu'est-ce que vous vous engagez à faire pour la jeunesse sénégalaise Et ce jour-là, il a fait un discours qui a marqué les étudiants. Humilité, générosité. Voilà deux grande qualité que je retiens chez ce monsieur qui avait toujours le temps pour nous. Et l'humilité va tellement loin que, à un moment de sa vie, quand tout le monde l'acculait, certains lui demandaient Maître, présentez-vous, il faut que vous soyez le prochain président. Goudi, ce n'est pas un secret, mais je pense que c'est un moment de vérité. Il m'a appelé la nuit, il m'a dit beaucoup de gens pensent à ça. J'étais avec son petit frère Abdoulaye. On était trois dans son salon à Anne. Il me dit Qu'est-ce que tu en penses Je lui dis C'est une très mauvaise idée de vous présenter en ce moment. Il me dit Je pensais la même chose, mais je voulais l'entendre de ta voix. Qui je suis, moi Qui suis-je Un petit rappeur, tu lui demandes son avis sur des questions aussi importantes. C'est ça la grandeur de ce monsieur qui a su écouter moi, et plus petit que moi, plus fou que moi. C'est pour ça que je me suis dit, ce monsieur, je lui dois tout. Il m'a appris l'humilité, l'intégrité, beaucoup de valeurs qui sont importantes pour nous autres Africains. Et voilà pourquoi aujourd'hui, quand là, il m'a dit, il faut venir, j'ai dit, je serai le premier à venir parce que ce monsieur nous a éclairés et j'espère que le Seigneur éclairera son paradis. Je vous remercie. Merci Didier, merci beaucoup pour euh, ces mots empreints de sincérité envers euh, l'illustre euh, maître Alun Badara Cissé di gërëm ñëpp ñi nga par exemple sa famille politique Benno Bokuyakar Aminata Touré mongifi la présidente Aminata Touré Jean Paul Diaz moom tamit fait na témoignage ci vidéo bi il a été avec nous du début jusqu'à la fin ba fi ñu toll nii ci mbir mi donc euh, ñu koy gërëm tamit monsieur le ministre Mame mon Niang a tamit def témoignage bu am solo ci vidéo bi wax ci loo xamante ni ne ñu bari dinañ contane pour dégg ko monsieur le ministre contane nañ trop chef de cabinet du président de la république ci téwayam ak euh, madame le ministre de la jeunesse Nene Fatoumata Tall mom tamit euh, kenn la won ci Cissé am amna solo trop et bo sa tenue sa retenue dans l'espace public man ay lañ ci tamit ci politique la donc monsieur le ministre madame le ministre trop si sa monsieur le ministre Mor Ngom Fofana mom tamit euh, kenn la won ci ndaw yoy nga xamanteni ni Alioune Badara Cissé euh, jàppale na len ngir ñu mag ci biir euh, alliance pour la république ak Biram Fay tamit mom tamit mo ngi ci jotay bi liñ doon wax légui né maître Alioune Badara Cissé maître Alioune Badara Cissé ñepp la. parti démocratique sénégalais tamit Yonne na fi benn délégation bu am solo bo xamanteni président Doudou Wade mom moko jité ñukoy gëreum bu baax diko sant moom tamit. honorable Toussaint Manga la àndal ak Marie Sow Ndiaye ak honorable Mame Diarra Fam moom tamit yaakaar naa dane woon bés bi bésam la moom moo koy def ak Nafissatou Wade ay kilifa tamit ci ci landerneau politique bi teew nañu muy Thierno Alassane Sall moom tamit moo ngi fi Abdourahmane Diouf moo ngi fi Youssou Ndour Dji Awadi Moustapha Diakhaté ak ñeneen ñi nga xamante ni au fur et à mesure dinañu jël li nga xamante ni moom mooy seen tur kenn ku ci nekk mënoon na ñëw fii taxaw partager li nga xamante ni euh, moom la seqoon ak Alioune Badara Cissé te kenn ku ci wax rek di nga ne Alioune man rek la seqaloon man def naa expérience bi bi ñu nekk ci comité bi mais à chaque fois que kenn di wax da nga naan xanaa kii maître moom rek la seqaloon alors que kenn ku ci nekk bokk na ak yow loo xamante ni li muy def ci yow mooy li dijjee wax léegi dafa mën dafa mën dimbali nit dafa généreux altruiste la woon bu dee bat bobu mën na koo qualifier altruiste la woon donc ñu daldi jox kenen ko xamanteni tam itam dafa cheminer ak mom ñu jox ko parole muy euh, maître Ousmane Gom. mom tamit nek ko xamanteni ni na ndar lañu ñu ba bokku baro bi ba ni nga xamanteni non lañu andé sen compagnon sur le plan politique mom tamit euh, vraiment biñu ko waxé initiative bi tamit mu saluer ko gunge ñu ci maître Ousmane Gom, bismillah asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu ñu ngi nuyu mbooloo mi fi teew yëpp di jiital ci nuyoo bi sëriñ Sidi Abdou Khadre Mbacke di teg ci loxoom nuyoo bu jëm ci sëriñ Mountakha Mbacke xalif général des Mourides ak sëriñ Cheikh Abdou Khadre ak sëriñ Moustapha ak njabootu Cheikh Ahmadou Bamba yëpp. di leen ziar bu baax a baax ñu ngi nuyu itam kilifa diine yi fi teew yëpp ak kilifa aada yëpp ah, di nuyu ñu fi teew yëpp mbokk yi yëpp ci suma tur mais itam ah, am na suma ñaari wóllëre yoo xam ni wóllëre Alioune Badara la woon muy sëriñ Makhtar Thian bu melax ak sëriñ basiiru gay bii bi Euh, nga xam ni kenn la woon ci Alioune Badara ñoom dañu nekk bitim réew mais bi ñu jegee mbir mi booba ba léegi ñu ngi may woo ni ma jottali leen seen nuyoo kon nag yóbbante àq la foog ma jottali ko euh, kàddu yi fi jot a jig ci wolof jóge ci Serigne Sidi ak Serigne Ahmadou Bamba Samb ak ñi fi jël kàddu yëpp ba ci Yuusu euh, tax na xëy na ci wàll woowu mën nañoo. Je ma sànni quelques cadeaux ci rek euh, pour wane li nga xam ni moom lañ doon wax melokaayu Alioune Badara Cissé euh, Alioune Badara c'était un homme d'honneur un homme de défi un homme de foi il n'y a pas d'éloge flatteur sans la liberté de blâmer ces mots de beau marché qu'Alun Badr Sissé affectionné résument à suffisance la personnalité multidimensionnelle de Maître Alun Badr Sa vie tout entière a été irriguée par les valeurs cardinales que sont l'honneur, le courage et la générosité, adossées à une foi inébranlable de croyants et de Mourit Sadir, qu'il assumera fièrement jusqu'au moment de recevoir son diplôme de doctorat au cœur de l'Amérique. Combattant de la liberté ou freedom fighter, comme disent les anglo-saxons, il s'était engagé très tôt, dès son retour au Sénégal, bardé de diplômes au milieu des années 80 dans la voie la plus difficile, celle de l'opposition au pouvoir en place. Et pourtant, il aurait pu choisir la facilité, vu son parcours et son profil, celle de, des lambris dorés du pouvoir, comme beaucoup de cadres d'alors l'avaient fait. C'est ainsi que nos chemins se sont croisés en cette période d'année de braise, engagés que nous étions auprès de Maître Abdoulaye Wade a posé les différents jalons de la conquête démocratique qui vont conduire notre pays à la première alternance de 2000. Ce que beaucoup de gens ignorent, ABC et moi, nous avions conduit la délégation de l'opposition d'alors à la commission nationale dirigée par le président Kebambaye et commission qui a élaboré le code électoral consensuel de 1992 qui va conduire notre pays à l'alternance démocratique en 2000. ABC a été sur tous les fronts de la conquête des droits et libertés, avec ou sans sa robe d'avocat, un simple militant ordinaire, comme il aimait bien le dire. Un homme fidèle à ses convictions, prêt à mourir pour elle, mais aussi un homme d'honneur, ayant un sens élevé de l'amitié et de la justice. C'est ce qui l'amènera à choisir le compagnonnage en 2008 avec Macky Sall, victime de brimades et de frustrations lors de sa traversée du désert hors du PDS, malgré toute l'affection qu'il nourrissait en maître Abdoulaye Qui ne se rappelle pas de l'appel pathétique qui lui a été adressé en plein meeting par le président de la République d'alors, maître Abdoulaye pour lui demander, pour le supplier, j'allais dire, de venir le rejoindre abaissé et resté droit dans ses bottes, auprès de son ami Maki, jusqu'à son avènement à la magistrature suprême, comme il le lui avait promis quand ils étaient 0 plus 2, comme il aimait souvent le rappeler avec son son humour taquin. C'est donc tout naturellement qu'en tant que ministre de l'Intérieur, au soir du 25 mars 2012, quand le président Ouad concéda sa défaite et voulut féliciter son successeur, le président Macky Sall, c'est tout naturellement que pour joindre ce dernier, je me suis adressé à Alun Badr Sissé, certes à cause de notre proximité de toujours, mais surtout parce qu'il était incontestablement le numéro 2 de la paire. Cette, victoire, cette victoire de Macky Sall, ABC y avait travaillé durement, mais surtout, il l'avait souhaité et prié pour depuis 2008. Puis, je puis en témoigner de moult manières. Mais l'épisode qui m'a le plus marqué, c'était en 2008, à Denver, Colorado, aux États-Unis au moment où, dans un stade avec 80 000 personnes, Barack Obama était en train d'être investi, Alun Badr Sissé, qui était à côté de Macky Sall et de moi-même, a tenu la main de Macky Sall et a commencé à réciter le verset du Coran, malikul mulk, mantasha. Il était en train de réciter le verset où Dieu subhanahu wa ta'ala dit que c'est lui qui donne le pouvoir à qui il veut. Et c'était sa prière la plus profonde et la plus chaleureuse en ce moment. Et ça, je l'ai rappelé à Macky lors des obsèques d'Alun Badra Sissé. C'est quelque chose d'inoubliable. En un mot comme en mille, ABC était un homme d'honneur un homme de défi et un homme de fidélité. À vous, jeunes hommes et femmes, qui portez ce lourd héritage, je vous dis ceci. Du haut du privilège de l'âge et de l'expérience, ABC a écrit les premières lettres de l'alphabet et y a consacré sa vie entière. C'est à vous et à vous seuls de porter haut le flambeau en écrivant après lui toutes les lettres de l'alphabet, de A à Z. Il faut que vous terminiez l'alphabet que ABC a commencé afin, afin que la flamme ne s'éteigne jamais. Mais je suis rassuré avec ce que j'ai vu ce soir, avec ceux que j'ai vus également, ceux et celles que j'ai vus ce soir, je suis sûr que l'esprit ABC va vivre éternellement. Enfin, je ne saurais terminer ce témoignage sans rendre un hommage vibrant à une grande dame qui a été de tous les combats de ABC, dans une discrétion et un dévouement absolu. Vous l'aurez compris, il s'agit de son épouse dévouée, sa moitié, son ombre, Madame Adja Nene Ndao. ABC me l'a confiée en 2001 dans un voyage mémorable vers les États-Unis. Et depuis lors, elle est devenue ma sœur, ma très chère sœur. Alors, Néné, à toi et aux enfants, je vous réitère ma compassion fraternelle, j'allais dire paternelle, et mon affection face au vide abyssal que nous laisse notre cher ABC. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accueille Alun Badra Sissé au paradis de Firdaus auprès de son guide Khadim Rasoul. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

ñuy jox parole nak ko xamante ni doom la ci maître Alioune Badara Cissé bokkoon ak moom lépp bokk ak moom jamono yi xeex pour con la conquête du pouvoir ànd ak moom te booba ba tey loolu la koy témoigner jamono bu nekk mu nekk ndaw boo xamante ni maître amoon ci moom yaakaar bu baax a baax a baax et je pense que ne ñiy gis euh, Néné fatou matatal ci espace public bi yépp xam nañ ne ku am tenue la ku am retenue la waaye ku am loyauté la avec euh, dévouement par rapport à ce que le président de la république madame la ministre vous avez la parole. donc nous précisons par rapport à la liste euh, témoignage

Je vous remercie, Pape Tibril. Mesdames et messieurs, chers invités, grâce soit rendue à Dieu, le Tout-Puissant, celui qui, à travers sa volonté exprimée, nous permet aujourd'hui Honorer la mémoire d'un homme singulier, à mes yeux, à bien des égards. Je veux nommer Maître Aline Badara Un père, un frère, un oncle pour certains, un intime pour tout un chacun. Naturellement, c'est une véritable torture intellectuelle que de vouloir parler de cet homme en un temps aussi bref, dans ce contexte si particulier, où l'émotion a fini de conquérir nos cœurs. Mais un bel exercice peut devenir facile quand on connaît la grandeur de l'homme. Une grandeur qui s'est déjà manifestée par sa taille imposante, son sourire permanent qui a toujours illuminé son visage, son exceptionnel talent oratoire et sa légendaire bonté. Maître Aline Badar Sissé fait sans doute partie de cette espèce d'individu en voie d'extinction en cette époque où la société perd ses valeurs pour les troquer contre une illusion communautaire qui ne dit pas son nom. Toute la classe politique aujourd'hui, orpheline, pleure maître Aline Badara tellement il faisait l'unanimité, de par son élégance et courtoisie, puisque séduisante. J'ai l'impression que c'est une personne que tout le monde, que le Tout-Puissant avait créée pour résoudre les problèmes d'autrui. C'est pourquoi je salue la clairvoyance et la perspicacité du président Macky Sall qui en avait fait le médiateur de la République, un poste qu'il a là comme un gant. Manifestement, son sens de l'écoute, sa solidarité agissante, sa bonté, son inconditionnel sourire, sa discipline, sa correction, sa disponibilité, sa forte personnalité, son ouverture d'esprit, son intelligence pratique, sa vision prospective, sa reconnaissance légendaire, son charisme à nulle part ailleurs, pareil, avait fini de faire de lui un homme qui focalise les attentions et fédère les énergies autour de lui. Mesdames et Messieurs, honorables invités, les membres de sa famille, ici présents, doivent être sans doute fiers d'avoir un parent pareil. Nous demeurons convaincus que s'il y avait un trophée à décerner à un homme politique pour son exemplarité dans le sens des relations, Maître Aline Badrassissé n'aurait pas de rival. C'est pourquoi nous jeunes politiques, qui nous sommes abreuvés aux sources de Maître Cissé, lui, garderons à jamais une haute estime, une grande reconnaissance et surtout une infaillible fidélité morale. En vérité, si nous avons tenu à lui rendre hommage appuyé, un hommage appuyé aujourd'hui, c'est moins pour décerner un satisfait couronnant son, riche parcours politique que pour le symbole que nous avons su identifier en lui. Il convient de dire que la solennité d'une telle cérémonie, quoique sobre, nous permet de le faire figurer parmi la constellation des références qui scintillent dans nos esprits. Pendant toute la durée de sa vie, trois traits saillants peuvent être notés parce qu'ayant servi, d'aiguillon à sa trajectoire, la foi en Dieu, l'art de contribuer à la perfection, la créativité permanente. Naturellement, Maître Cissé a toujours posé de grands actes. Sa vie est une avalanche d'actes majeurs sous-tendus par une foi inébranlable. Cela d'autant plus vrai que malgré les vicissitudes du temps, il a su garder la tête haute et transcender les difficultés inhérentes à la vie. Et ce, avec une modestie qui force le respect. En effet, pendant toute la durée de sa vie, pendant toute la durée de sa maladie, il a gardé la foi, le courage, la dignité pour ne jamais flancher dans cette épreuve jusqu'à ce que la grande faucheuse ait raison de son âme. Il est parti en silence, en douceur, sans fatiguer personne, se distinguant comme à l'accoutumée par la noblesse de son caractère. Repose en paix, cher frère, cher oncle, cher papa. Tu resteras à jamais dans nos cœurs si nous sommes convaincus que nous pouvons, ne pouvons point vous faire revenir, nous sommes toutefois assurés que nous pouvons retourner vers le Tout-Puissant Allah, seul détenteur des destins individuels et collectifs, pour formuler des prières afin qu'il vous pardonne et vous agrée au paradis le plus élevé. Je préfère m'en arrêter là parce que je suis totalement envahie par l'émotion et je vous prie de m'excuser. Merci. merci beaucoup madame le ministre Néné Fatoumata Tall koy gërëm bu baax ci baat yi nga xamante ni yëkkati na ko fi dañuy wax ne wax bu jógee ci xol ci xol lay dem waaye bu jógee ci nopp bu jógee ci tuñ ci nopp lay yem te kàddu yi mbokk ak ñun ni wóor nañu ne ku jaxasoo woon ak moom la te lépp mënuñu koo wax waaye comité bi am na ci taxawaay bu am solo boo xamante ni am na ko ci dafa am benn kilifa bu ma woon ne ma ndax euh, Alioune Badara Cissé lan lan nga jàpp ci moom ma ne ko il été élégant même bu ngeen toogee di lekk sax ba ci lekk sax daf daan ci wane élégance jusqu'au bout donc ku ku doywaar la woon nit ku màgg la woon te nag euh, ñoom duñu ñu faatu am na nit yu màgg yoo xam du ñu fi jóge mukk buñ fi jógee ci la seen ci lañ fiy gën a nekk ci la seen legg di gën a nekk waaye ci la leen ñeneen di gën a inspiré te sunu borom liñ ko lebal rek loolu la lay fay préoccupation bi mu amoon pour la génération future tax na génération yi ñëw ñooñu sax xam naa ñoo ciy gën a profité ñi nga xamante ni ñoo jëflante ak moom loolu lu ñu njort la xam naa ne kon dañuy sans transition on va regarder une vidéo qui a été faite une série de témoignages par des gens qui l'ont fréquenté, qui l'ont connu, qui l'ont aimé, qui l'ont apprécié. Donc sans transition, juste après la vidéo, ce sera maintenant place au panel de très haut niveau, Inch'Allah, Régie, si c'est si bon, on y va. À la une ce soir, pluie déloge à l'endroit de Alioune Badara Sissé. Proches, amis et collaborateurs ont tenu à lui faire un dernier hommage. Des témoignages qui montrent la dimension de l'homme que le Sénégal vient de perdre. Alioune Badara Sissé était un homme multidimensionnel. C'est l'un des, euh, plus éclairés, des plus généreux euh, de sa génération. L'annonce de la mort d'Alun Badara a foudroyé plus d'un. En une fraction de seconde, l'on s'est rendu compte d'une perte incommensurable. J'ai jamais vu un homme d'une telle grandeur. Le proverbe dit les bons meurent jeunes. Alun Badara n'avait même pas l'âge de la retraite, il n'avait pas 65 ans, il n'avait pas ces âges-là. L'unanimité dans la une des journaux le lendemain de son inhumation à Touba, ses proches, amis, camarades de parti et collègues gardent des souvenirs encore vivaces d'un homme d'exception aux qualités rares. Il était, je dis, au-dessus du lot. C'est la vérité. Alioune Badara Sissé, c'est d'abord un curriculum vitae impressionnant. Avocat à la cour, inscrit au barreau de Dakar, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien secrétaire général du gouvernement, une carrière politique accomplie, mais aussi un parcours universitaire remarquable, ancien professeur de langue à Biff Senior High School, multidiplômé dans plusieurs universités américaines, françaises et dakaroises. Un commis de l'État au service de son pays et un apôtre distingué du savoir. S'il a fait ce parcours brillant, c'est grâce à une éducation exigeante

Il était toujours parmi les meilleurs élèves de toutes les écoles qu'il a fréquentées. Omar Bassirou est l'un de ses meilleurs amis une amitié longue de 50 ans. Ils ont fréquenté l'école ensemble. J'ai a fait que les notes que Badara avait dans toutes les matières, à part les mathématiques, c'était des notes impressionnantes. 19, 20, 19, 20. Donc vraiment, ça nous impressionnait, nous, comme, élèves dans cet établissement. Et malgré ça, il était extrêmement humble. C'est un surloué qui a euh, sauté des classes à l'école primaire. Euh, il a eu euh, donc euh, son prix concours général. C'était en anglais, je crois. Et ensuite, le bac avec la mention. Sa carrière universitaire et politique n'a ainsi pas surpris ses proches qui retiennent, au-delà de sa virtuosité, ses qualités humaines hors du commun Générosité, sens du partage, altruisme, fidélité, humanisme sont autant de superlatifs utilisés par ses acolytes pour le qualifier. Abdurrahman a été son chauffeur pendant une quinzaine d'années. Sa rencontre avec ABC a changé sa vie. Quand j'ai commencé le première verbe bi dama xalaatoon sax euh, par journée la par jour parce que ça yi ñu wàccee mu jox ma dara saa verbe ñu wàccee mu jox ma dara ba weer bi dee mu jëkkatiwaat mani ni ah lii de la ndax man ko xamanteni ni da nga dan xey di daw dépense loy def dépense sa kër mu teul wèr bi avant muy dé nga joxé dépense sa kër ba mu mat wèr dé ñu joxat la lolu xewal la. ñu am ak mom ku ci jang ba am bak tonton ne bi baa ngoog compétition mu bi bango baa dama jang man nak man de maag sama njaboot amul fay dañ fay ñaanal yalla waaw lima ma wax nag dama ko wax sama tuur rakk yëpp ah, waaw ndax seetaanul kenn ndax ki la yóbbu nag sama yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag da seetlu la dara te ci tabam rek mën naa la wax ni lu ne defal na ko ndax may na ma kër Dakar may na ma kër Touba Touba dafa tabax tabax mu ma yow gi ñuy ma oto na Makka. Mon père est un homme d'envergure internationale Euh, il est tout à fait normal que dans une vidéo dans laquelle on lui rend hommage, qu'il y ait du français, de l'anglais, et ne soyez pas surpris qu'il y ait du chinois. Ni Son fils, Babacar, a été impressionné par sa capacité à répondre présent pour aider n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. He was always ready to help. You would call him at any time, he'd just get up. I have to go here, I have to go here. this person needs me. Even we be sometimes but you need to rest sometimes. You need to turn your phone off. No. He would not. He'd be on his phone till 3 o'clock in the morning, 4 o'clock in the morning. He was aware of everything. Sometimes even now, I, I'm thinking, how could he know so many people and how could he keep in touch with so many people? At least 2,000 people can come up to me and say, I just talked to him a few days ago. I was with him this day. You really wonder, how could he do this? <laughs> Sa sollicitude, tout le monde a bénéficié, notamment les couches les plus défavorisées de la société. C'est l'exemple des enfants talibés. Aux côtés de Néné Camara, présidente d'Action Sénégal-Belgique, il n'hésitait jamais à œuvrer pour le bien-être des enfants marginalisés. On reçoit, nous, dans notre centre, exactement 3000 enfants par mois. Et là, il, il offrait à manger à 1200 enfants. Euh, il trouvait aussi que les enfants venaient se laver dans notre centre à l'eau froide. Et donc ça, ça ne lui plaisait pas trop. Et donc euh, il nous avait offert euh, aussi un chauffe-eau solaire pour que les enfants puissent se laver à l'eau chaude. il nous a aidés vraiment dans beaucoup de domaines, vraiment. Au vu de ses nombreux séjours à l'étranger et des fonctions qu'il a occupées au service du Sénégal à l'extérieur, ABC n'a jamais tourné le dos à la diaspora. Boubacar Sey, président de l'ONG Horizon sans frontières, qui s'occupe des migrants et sénégalais basés à l'étranger, également ami d'Alun Badara, en témoigne le mieux. Le plus grand euh, défenseur de cette diaspora, c'est Aline Badara Il a toujours été à l'écoute de cette diaspora. Il a toujours été là pour des solutions alternatives par rapport à toutes les problématiques que nous vivons dans la diaspora. Comme euh, il a laissé un vide, un vide immense. Nous sommes tous endeuillés, nous sommes tous anéantis. Alun Badara Sissé était également un homme très sympathique, modeste et plein d'humour. Euh, je me rappelle bien, un jour, euh, en cours d'espagnol, le prof posait des questions. Quoi. Lui, il était déjà en avance et il comprenait très vite. Chacun voulait s'approcher de Badara pour avoir une phrase à donner à son, à son professeur. Un, ami de classe lui pose des questions pour qu'il lui donne des phrases afin qu'il puisse vraiment montrer au prof qu'il est au Japon, quoi, en espagnol. Barara lui dit, il faut lui dire, euh, soy un conejo. Toute la classe s'est mise à rire, quoi, parce que nous aussi, on ne comprenait pas, conejo, c'est quoi Et du coup, comme le gars avait des oreilles un peu longues, tout ça là, donc il ressemblait plus ou moins à un lapin, bon, donc ça, c'est le dit en passant. Donc, le, prof était là, pour, étonné que, que quelqu'un puisse euh, s'imager à, à un lapin, quoi. Et quand on a compris, ça crée un dégât et une bataille vraiment rageuse dans la classe. On a rigolé sur ça, bon, donc vraiment. It's only when we are alone that we basically can have man-to-man -man conversation. But when we're among people, it was jokes on jokes on jokes. J'aimais bien le tchéboudjen. Le tchéboudjen, à chaque fois que je voulais qu'il vienne me voir, je lui dis, ah, aujourd'hui je vais préparer du de maille. Mm-hmm. Il me dit, ah, maintenant il faut bien chauffer ça et qu'il y ait des croûtes. <laughs> donc voilà. Euh, donc, euh, donc euh, des choses comme ça, parfois, c'est le grand intellectuel, mais il peut se mettre aussi au même niveau que n'importe quel Sénégalais. Sa gentillesse, son grand cœur, son écoute, son humour, c'était vraiment quelqu'un de rare. Hein quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un de rare. J'ai jamais vu, j'ai jamais vu un homme d'une telle grandeur. ABC s'est révélé au grand public en 2012 avec l'arrivée au pouvoir du président Macky Sall. Il a occupé le poste de ministre des Affaires étrangères du premier gouvernement du régime apériste. Son rôle dans le succès de l'Alliance pour la République a été prépondérant. Il a été un catalyseur, un bon chimiste, on dit un catalyseur. Un catalyseur, c'est cette substance qui aide à accélérer des réactions chimiques. Il l'a été. Faciliter la rencontre, faciliter les débats d'idées, faciliter la convergence autour d'un idéal, élire le président de la République et après voir qu'est-ce qu'il faut faire. Il a été ce catalyseur, ce, ce, catalyseur qui a donné à la jeunesse de la paix cette volonté de faire face. Fidélité, éthique et dignité sont les maîtres mots de son parcours politique. Jean-Paul Dias, membre de la coalition au pouvoir Benno Bokyakar, garde un souvenir marquant des valeurs défendues par ABC en politique. Après qu'il ait, quitté le gouvernement, j'ai su, ça il ne me l'a pas dit, mais je l'ai su, j'ai su que un poste qui m'avait été proposé, pour lequel j'avais été pressenti, lui avait été proposé. Il l'a décliné parce que ça m'avait été proposé. Il a dit non, ce poste est proposé à un tel, je, n'en veux pas. Alors que c'était un poste important. C'était un homme qui avait, qui avait beaucoup d'éthique, beaucoup de... Vous savez, ce type d'individu-là, ça ne peut pas être tricheur et ça ne peut pas être opportuniste. si jamono nga politique waxante lu ñaaw wor sa moroom tey yaa ngi fii ëllëg yaa ngi fii du ñàkk xam-xam ñàkk xam ni ngay waxe ku jël Alioune won ka sénégalais yi daanu xam ni nit mën na nekk politique te bañ xajamal ay jikkoom Alioune nag mosul xajamal benn yoon ay jikkoom ñin ko yare woon ñin euh, ko yare woon kooku mosul nangu ko xajamal moi ABC m'a dit beaucoup de bien sur le président Macky Sall et, et, et je voyais la sincérité avec laquelle il le disait euh, je ne l'ai jamais entendu une seule fois dire du mal ou faire allusion d'une façon assez négative ou nuancée sur une personne. Ça, c'est une chose extrêmement rare. Il était, je dis, au-dessus du lot. C'est la vérité. Alune Badara Sissé n'hésitait jamais à se démarquer s'il avait des désaccords sur la manière dont le pays est dirigé. Le dernier exemple en date, les violences de mars 2021 avec la mort de 14 personnes suite aux manifestations consécutives à l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko. Pour lui, ces manifestations étaient prévisibles. Le médiateur de la République du Sénégal, dont l'autorité est indépendante, a lancé un avertissement au gouvernement. Il est important que nous comprenions que nous devons marquer une pause et parler à notre jeunesse, parler à nos enfants. Il est important également que nous parlions à nos autorités et qu'on leur fasse entendre le langage de la vérité, mais également celui de la sagesse. Cela va dans tous les sens. Et nous sommes au bord de l'apocalypse. Moi, je pense que son discours devrait interroger, même interpeller euh, notre jeunesse. Moi, j'en fais partie. Euh, nos élites, nos familles, chacun, s'il reste dans son petit coin pour l'écouter, euh, va tirer une leçon ou un enseignement qui lui servira de brévière ou de, solution euh, pour régler les problèmes. Parce qu'il faut le dire, euh, notre cher Sénégal traverse des moments extrêmement difficiles. Euh, il est notre devoir de s'en inspirer pour essayer de construire un avenir radieux pour ce pays. Ça, la position qu'il a prise, c'était pas, elle, ne correspondait pas à celle des autres qui ont fui pour aller à Dubaï ou aller se réfugier au Maroc ou aller, je ne sais pas moi, à Sali ou dans des grands hôtels. Il a assumé, lui, personnellement, physiquement, intellectuellement, politiquement. Ça, c'est vrai. Et ça, c'est admirable. Une attitude admirable qu'il puise dans sa foi en tant que fidèle musulman est alibé mouride. Son attachement au mouridisme est l'un de ses traits les plus caractéristiques. Son guide religieux, Serigne Moustapha Mbacké, est celui qui en parle le mieux. dafa doonoon taalibe bu dëggu loolu nag may na ko li mu bëggoon mu am ko ndax li mu bëggoon mooy sëñ Tuubaa sëñ la jóg rek yàlla tawféexal ko mu bëgg ko ku bëgg sëñ Tuubaa bëgg gu wër am nga ab yóbbal fee ñu jëm ni ko sëñ Muntaxa waxoon ci bu mu fi jógee bëgg bëgg gi mu bëgg sëñ Tuubaa rek doy na yóbbal fee mu jëm Aline ba mu nekk extérieur de découvrir sëñ Tuubaa amatul sago si sëñ Tuubaa teel na ñun bi nu jógee université ñoom ñoonu remplacé doon étudiant Mourid yi nga xam ni ñoo taxaw université di xeex di wane sëñ Tuubaa il me disait moi mon réconfort c'est d'aller à Touba m'enfermer, de temps en temps aller plier à la mosquée de Selim Touba et revenir chez moi et apprendre mes khasaïs. Ça, c'est la dimension de l'homme. Le détachement à la chose. Je pense que Touba était un endroit de recueillement pour lui. Même si son départ a attristé sa famille, ses amis et tout un pays, Alun Badara a accompli sa mission sur Terre de la vie. de ses proches. deug deug deug la wër nañ torop mais suñu xel dal na ci mom ndax bu ko yalla fay xolam fi mu nek du fa jaxlé bokku na ci tawfiq yi mu am and na ak mom ba yobbu ko ci seigne saliou mbacke mu talal ko loxom wax ko lim bëgg lepp seigne bi ñaanal ko te loolu mo mako séré ñu and fa mu yobbu guddi mu wax mu wax seigne saliou lim bëgg lepp ak lim yéene lepp seigne saliou ne ko talal sé loxo mu ñaanal kon koku borom tawfiq

wante jàpp naa ne bu amee ñu am initiative pour sargal sëñ Alioune Badara Cissé war naa ci mën a sànni ñaari kàddu ñoo ngi gërëm mbokk yëpp am di jàmm yi xarit yi Sénégal yëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di gërëm diaspora bi ndax bi bi amee gis nañ seen taxawaay te boobu ba léegi yéen a ngi suñu wet mu oyofal ñu mbir mi ki ngeen di sargal nag yéeyoon na sargal bi ndaxte nit ku baax la woon nit ku bëgg njaboot suñu Alioune Badara Cissé war naa mën na wax ci moom ndax nit ki boo partagé moom trente-trois ans ci sa vie war nga koo xam ba mën na témoigner ci moom nit ku baax la woon nit ku bëgg njaboot nit ku am valeur gor bëgg yëkkati nit ci kaw wàcce boppam ci suuf ñàkk nañ ko lu rëy rëy waaye ku am yàlla ñàkkoo dara alhamdulilahi rabbil alamin sama doom nee na ma maman papa buñ ko jooyee te wax na dëgg ndax li ñu gis li mu am tabarkàlla macha allah ñu ngi koy ñaanal yàlla bu ko ca jiitu ci bàmmeel suñu Alioune Badara yàlla na xippee aljana yu firdawsi keppaaru Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla na dajeeg sëñ Touba ak sëñ Abdou Khadir wasilaam yàlla na suufu tuubaa sedd ci kawam yàlla na ko ji àll jéggali bàkkaaram bi jaay Seydi mu jërëjëf vidéo boobu mënul woon a ñàkk ci ndaje bi mu nekk ay témoignage yu am ci solo ñu ci remercier ñi ci participer yépp kenn ku ci nekk rek euh, témoignage am nekk euh, lu am solo ay valeur yu am solo yu ñu bokk ak euh, ñun ñun tamit comité bi ñuy sant yàlla bu baax léegi on va démarrer le panel tout de suite avec le professeur Mamoussé Diagne en compagnie de maître Boukounta Diallo du professeur Fatso Sar et d'autres sommités qui vont venir partager avec nous du monde universitaire sur un sujet hautement important et symbolique sur l'éthique et la politique. Messieurs les professeurs, c'est bon. Euh, madame ministre tamit di gërëmaat euh, wa parti démocratique sénégalais wa Benno Bokk yakar yëpp yi nga xamanteni ñew nañ ak ñeneen ñi nga xamanteni aussi force vive de la nation lañ les syndicalistes euh, ñi nga xamanteni tamit ci citoyenneté la ñuy yëngatu ñu ñu yónnee ay message di ñu témoigner li nga xamanteni mom lañ seqoon ak maître Alioune Badara Cissé euh, ñu ci cité sunu xarit Abou Diallo mo ngi ñuy message di ñu wax nañu bi ñu yëkëté pétition bi don ko signer pétition citoyenne maître ci ñi leen njëkk dalal la bok donc Ousmane Ndiaye dàggoo benn xale bu bëggoon maître tamit te jotu ko xam sax waaye def ci moom benn liggéey bu am solo benn tableau boo xamante ni euh, il est là Ousmane Ndiaye Dago su fekkee ne moo ngi fi mu ñëw remettre tableau bi à la famille de maître Alioune Badara Cissé avant ñuy démarrer li nga xamante ni moom mooy panel bi Ousmane moo ngi fi. Ousmane si fekkee moo ngi fi euh, tableau bi rapidement nous démarrer le panel et après juste après le panel il y aura les discutants et ay kilifa dinañ ci la parole yi nga salle madame la présidente euh, Aminata Touré Ousmane il est là Il remettre euh, le tableau à la famille euh, Aminata sauf fait que mën nga ñëw Hadim, Hadim, Hadim remettre le tableau <coughs> allez-y il a tenu à faire ce tableau. Maître Alun Badra Il veut juste témoigner, oui, deux mots, juste deux mots. Oui, oui. Salam alaikum. Je euh, voir wax de ce tableau parce que tableau bi important. importance euh, maître Alun Badrississé ben yon la laa mos ak et on est resté deux heures de temps donc man xamante wu ak mom seulement élection municipale yi amoon en 2014 c'est la ñu ma pour ma photo ko mais photo bi ma koy photo nak si la ma wonee moom xam-xamam xam-xam bi nak moy si biir waxtaan won na ma parce que man artiste là donc bi ñuy waxtaan mu wax ma ay Rubens di ma wax ay tour yo xamni man xalaatu mo né yépp xam na ko te art comme ni ko nekk art dafa nekk loo xam on est dans l'abstraction, toujours on est dans l'abstrait, comme Yalla ni mu nekk abstrait bon les lu ñuy loo euh, comment dirais-je boo comme ni ma euh, le vent est là mais personne ne peut dessiner le vent parce qu'on est dans l'abstraction, tout est abstrait donc moi tax man il faut me jël li nga xam ne defaroon naa ko mënuma parce que essayé depuis 4 ans 5 ans mais mënuma ko gis

Pour nous aussi, au quotidien, il était un maître, il était un père pour nous et il était un repère pour nous. surtout ci une valeur intrinsèque yi nga xamante nit ki mënu ko ñàkk chevillé à sa pratique au quotidien professeur Mamou Diagne merci euh, professeur merci beaucoup euh, d'avoir bien voulu répondre à notre invitation Maman tamit de disponibilité Boumak. professeur si vous êtes OK Professeur, si c'est bon, on peut démarrer le panel. On sollicite votre attention. Professeur, Régie, est-ce que le micro est bon Merci. Merci. <laughs> Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. La salle commence d'ailleurs à se vider parce que lorsque nous sommes arrivés les uns et des autres, il n'y avait plus de place pour s'asseoir et il ne manquait parmi ceux qui ont ici décliner les témoignages que Maître Alun Badare Sissé lui-même. C'était donc Maître Alun Badare Sissé parlant à Maître Badare Sissé, c'est le seul qui manquait dans cette salle. Et chacun de nous rêve à cette soirée, à ce rendez-vous immanquable avec le bon Dieu qui peut choisir le plus lointain possible, mais qui de toute façon est inévitable. Il pense au monde qu'il y aura derrière lui pour parler de lui. J'espère en en, disant du bien. Parce que ce qui a été dit aujourd'hui ne pouvait pas tenir dans une seule journée. C'est pour cela que le panel que j'ai l'honneur de diriger, ce panel aura finalement à parler très peu, à résumer tout ce que nous avions l'intention de dire en quelques mots. <coughs> Indépendamment des présentations que je ferai de ceux qui sont là à côté de moi, en ma compagnie, je parlerai très peu de Alioune Sissé J'en parlerai d'autant plus peu que j'ai déjà dit sur lui tout ce que j'avais à dire. Tout ce que j'avais à dire, c'était d'affirmer et de confirmer qu'il était un homme de bien et en disant un homme de bien j'entendais par là un homme qui au-delà de la tombe en ce moment interpelle directement chacun d'entre nous en son nom et prénom et s'adresse à lui directement en lui disant la vérité qui est la sienne. Aujourd'hui, nous sommes tous, non pas devant quelqu'un dont nous, allons parler, que devant quelqu'un qui parle de nous, de chacun de nous en particulier, et dans ses rapports avec lui-même, avec le monde et avec autrui tout ce que nous avons entendu ce soir comme témoignage se résume en un mot que quelqu'un a eu à évoquer, la succession des trois premières lettres de l'alphabet A, B, C et de devoir les continuer jusqu'à la lettre Z pour épuiser tout ce que nous aurions eu à dire sur lui. Je fait tout à l'heure dans la vidéo. Oui, euh, je, je m'appelle Mambeigna, je suis ministre-chef de cabinet du président de la République. Euh, j'ai connu ABC dans le salon du président de la République. Euh, nous étions dans l'opposition temps. Et comme je l'ai dit dans la vidéo, c'est ce qu'il a fait pour notre cause commune. Je pense que et est, très grand. Euh, à l'image de sa grandeur, il a été d'un apport décisif, surtout dans l'organisation de la jeunesse et des intellectuels, pour euh, faire face, pour faire face au régime d'antan. Je pense que vous pouvez vous imaginer la détermination qu'il fallait, l'engagement qu'il fallait, la mobilisation intellectuelle qu'il fallait, l'engagement physique qu'il fallait. Je pense qu'il a été de tous les combats pour qu'on en arrive à ce stade-là. Euh, je pense que nous, nous, serons à la hauteur de, son engagement et de, ses sacrifices parce qu'il le faisait que parce qu'il était convaincu qu'on avait le bon projet. Donc je pense qu'aujourd'hui, notre rôle, c'est de, nous donner les moyens politiques pour euh, que cette volonté qu'il avait, cette ambition-là qu'il avait pour notre pays, qu'on puisse le réaliser. Tout à fait. Aujourd'hui, dans le climat sociopolitique sénégalais qui est en proie à des tensions vivaces qui inquiètent la population, comment on peut transposer les conseils, les enseignements de ABC pour rehausser le pays Oui, je pense que c'est quelqu'un qui a toujours euh, œuvré pour la vérité. Je pense qu'il suffit tout simplement de dire la vérité aux gens. Ne pas, ne les narguer, ne pas raconter des histoires, ne pas véhiculer aussi des infox, comme on dit, euh, qu'on travaille sur la base de, de, quelque, chose de vrai. ABC, c'est la sincérité. Euh, ABC, c'est transmettre la, situation réelle, apprécier la situation réelle, ne pas se faire euh, des idées euh, qui n'existent pas d'ailleurs, mais mais, mais, mais, affronter aussi la réalité. Je pense que si on se limite à dire, à se dire les vérités, le pays peut, demeurer stable. Parce que quand même, il faut rappeler que le, le Sénégal a des institutions très fortes on a une tradition républicaine qui, dépasse 50 ans. Ce n'est pas ces genres d'activités qui pourront déstabiliser. Mais euh, ce qu'il faut faire, c'est renforcer notre ancrage aux valeurs républicaines. Certes, il faut reconnaître que de nos temps, il y a ce cette manque de maturité politique de certains hommes, que, que ce soit dans les deux cas, hein, il faut le reconnaître mais quand même qu'on arrête, qu'on arrête encore une fois, tel qu'il le disait, de, de, se, de, se, de, se, battre pour des privilèges personnels, mais qu'on se batte pour le pays. Ça, c'est abaissé. Merci beaucoup, M. Nyang, hein, pour ce vibrant hommage. voilà <laughs> donc euh, tey moi, ce ce sentiment par rapport à ce jour-là, qui nous moom euh, le ki nga maître à euh, l'université waaw yëg-yëg peut-être da ngay fàttaliku nit ki après nga am lu metti parce que nekkatu fi parce que am na foo xam fa jaaree ak nit wax dëgg yàlla ba bés ba koy fekki ji sa xel du denc ci moom ndax wax ju baax jëf ju rafet ak dëggu bi ABC amoon man bi koy xam maa koy xam ci saalu président Macky Sall président Macky Sall nekk ci euh, début wu euh, créer euh, mouvance pour dem jëli réew mi ñu nek di tabax ben projet buñ amone ci réew mi mu bokk ci nak wax deug yalla ñi ci gënon xarañ bokk ñi ci ëppoon Pastef waaye tamit bokk ci mag magal xalé ya fa nekkoon magal intellectuel ya fa nekkoon euh na nako ndax taxawayam mënoon na ndax deggom mënoon nako ndax ngorom mënon nako ndax njangam donc euh, wax deug yalla ko xam ci jamono yoyu ngeen jall ba exi fi ni ba tay mu waccu suuf mu wacc euh, wacc liggey defena buñ ko dé sargal sa waref ak mom moy na nga ñew tew ñew tew pour fatali ñew tew pour seede waye tamit ñew tew pour wan xalé yi ni ko jëf lu baax dina taxa am lu baax waaw euh, xam nga mën nee naa la bi ma koy xam ndaw laa woon li ma jàng ci moom rek laay wax mooy nit ki da ngay jub da ngay maandu da ngay dëggu boo jubee maandu dëggu defe naa loolu mooy éthique et xamoon na valeur républicaine yi ñuy wax waaye maître xamoon na ni que mën na bañ a bokk ak jikko yi ñu fii ñuy wax Sénégal benn jour mas nañuy wax bay tudd dugg ci waxi liberté mu ni ma liberté ci tubaab yi fii libertinage la ma ne ko lu tax mu ni ma fii duñu saaga doo saaga sa jur doo wax sa jur waxoo dëgg doo xotti wor ma mag doo wuññi sutura nit loolu am na culture yu ko nangu ci tubaab yi mais fii ci réew mi méngoowul donc maître xamoon na valeur yooyu nan lañ koy boole ak suñuy jikko bañ mën ko jox yenn ndaw yi donc ndaw yi wax dëgg yàlla bari na lu ñu mën a jàng ci wax yi bari na luñ mën a jàng ci jaar-jaaram bari na luñ mën a jàng ci ay discours ay discours am méngoo woon tamit ak li muy dund mu doon yàlla na ko yàlla xaare àjjana waaye tamit modèle la ci jeune ci jeunesse sénégalaise et gëm naa ni fii ak i at i at i at jeune sénégalais bu bëgg a dugg ci politique boo liiree li mu bind defe naa dina am lu mu yokk lu bari ci ci yow merci beaucoup. voilà kon lii leen leen indiloon fi nga xamante ni moo euh, grand théâtre jeexagul témoignage yi jeexagul donc damay waaw damay recevoir ba ci témoignage yi nga xamante ni moom la ñuy def encore une fois ñu ngi grand théâtre journée bu spéciale boo xam ni dañuy jéem a rendre hommage ki nga xam ne mooy maître Alioune Badara Cissé donc euh, tey yëg-yëg bi. waaw yëg-yëg bi de moom bu ma ñëwee fii wax dëgg yàlla euh, sama xol sedd ndax euh, Alioune Badara moom lu ko waay defal rek yeyoo na ko bu fekkee bi mu amee ci suuf téeméeri fan ak léegi ay nit mbooloo mi daje fi muy mbooloo mu am solo kon liñ ci mën a jàngal rek mooy Alioune Badara Cissé yàqutu dundam léegi li des na mooy ñu ko fa mu nekk suñu borom subhanahu wa ko àjjana li nga xam ne liggéey bu mu sumboon la ci àdduna itam ñi nga xam ne ñoo organise bis bii def lu ñu mën ngir mu àggale autrement dit c'est vrai jogé na fi waye on est en mesure de rendre Alioune Badara Cissé immortel loolu moy lan yene bimu amone ci réew mi am ko ci nit ñi ñi mu fi bayyi ñu dox ci lu ñu mën ngir àggale ko kon lu metti la wax deug yalla ndax man Alioune bi muy bëgg dem tabaski laa ko mujj gis ma yendu kërëm ñu bari yu ñu sumbu lool waxtaan ci mu waroon bu desewaatee tabaski ñu àggale ko mu dem li nga xam ne mën naa la ko cee wax soxna si mooy Alioune dama xamoon ci moom yaari yëf mu demoo problème xamoon naa ne bëggoon na mandat bi gaaw a jeex ba mu ñibbi Touba mandat bi daa jeex mu ñibbi Touba affaire bu doy war a ngi noonu. merci beaucoup. merci beaucoup merci beaucoup donc je pense que tu suba ba euh, c'est seede bi qui la ki nga xamante ni maître Badara ancien médiateur de la République en politique budgétaire en euh, am ay fonctions recevoir depuis ce matin on est là di recueillir ay témoignages les mots sont les mêmes les témoignages sont les mêmes un homme humble un homme simple charismatique euh, éloquent voilà donc loolu rek la ñuy tu ci suba ba léegi wante du un témoignage Les sax mënuñu ko wax waaye dañuy essayer recueillir le maximum de de de témoignages possible. Euh. waaw man may Mamadou Ngomnia, di DAGE ministère des sports nekk euh, xaritu Aline Badara Cissé doomam lay wax sa ndax ay moromi doomam la. Euh, maa ngi ko xamee kër président de la république Fann résidence à l'époque ñu nekk opposition donc euh, mën naa ne si ñu leen doon ataayal ba ñuy bind ay texte euh, alliance pour la république si la bokk doon leen fekk ci case ba ku xam kër ga xam ne y avait une case bu fa newoon donc euh, muy koo xam ne daf ma yàgg impressionné si talent yi mu amoon parce que lépp lu ñu doon discuter rek nekkoon na koo xam ne amoon na la réponse langue yep la doon wax xam-xam boroom xam-xam bu mag la woon donc muy ku ma impressionné hein. à l'époque ma nekkoon étudiant à la fac de droit donc muy koo xam ne dama doon ñaan yàlla daal vraiment mun na for ci ay xam-xamam mun na doon mu doon suma référence et que bi ñu duggee ci politique également mu nekkoon suñu modèle si lépp heure bu ma activité Fatick day jóge ba Ndar taal otoom def ci carburant yam ànd ay nitam ñëw présider ko ñakuma won ay kilifa yu dekon fatik yu ko mënoon a def waaye li ñu seqoon ak estime bi mu amoon ci man taxoon na heure bu ma xewlee mu ne ma man maay présider activité bi man maay présider manifestation bi te heure bu jafe-jafe amoon entre ay leader yu nekk ca biir dëkk ba dina soldaalam ñëw dox ci jàmm ba jubale leen donc vraiment disparition yam perte bu mag la pour Sénégal perte le président de la république mais également pour Ndiaboti alliance pour la république donc alors Taïdi, en tant que jeune ban message que lancé à l'endroit de des jeunes peut-être que parce que nous avons jaar nous discours nous nañ en tant que jeune am chance fréquenter message lancer à l'endroit de la jeunesse sénégalaise ci politique et éthique surtout waaw message bi ma leen di lancer mooy ku jàng ci Alioune Badara Cissé mënoo un jeune violent donc le lu mu doon wax ci xam-xam la koy teg loolu li muy won jeunes yi que wut xam-xam du wess et que Sénégal bo bëggee bokk ci ñi nga xam ne ñoo koy doxal ba boo waxee parce que aline Badara Cissé occupé wuloon nekkul président de la république nekkul président assemblée nationale jiitewul yenn institution yu mag yi waaye tey bu ñuy wax xam-xam

pour mon exister pour mon a seigneur mais pour mon nek également donc loolu ku nek jang ci aline Badara c'est rek munoo nek un jeune bo xam say arme violence la say arme mom moy politique sans conviction sans valeur ndax ko xam bi ngay opposé wu Ablaye wad wona la nga baña trahir ki nga don andal nek ak mom opposition nga ñew nek ak mom pouvoir tay gënoon ko jege munoon na fa dess mais dëggu ak namu mu taxna nguur taxu ko woon jogé ci ay valeuram donc tay war nga mëna def politique mais and ci valeur yoyu tay xamna né yalla bolé won na leen ñom ñaar mook le président de la république ñuy ño xamné yar lañ leen xamé yara tax ñu am li ñu am yépp donc tay limay ñaan les jeunes sénégalais surtout la jeunesse ñu xam ne en tout cas lu la yar mayul indiscipline mënu la ko may donc man loolu laa jànge ci keppaar yi ñooñu mooy que ne lépp lu may def naa ci jiital discipline waaye lépp lu may def aussi naa nekk un jeune boo xam ne damay dem à la quête du savoir parce que xam-xam boobu suba moom moo may dimbale ci lépp luñ ma mun a dénk ma mun ko doxal ba bañ a gàcceel Sénégalais jërëjëf merci voilà donc euh, Kadoui bendela bendela la bataille donc ñuy recevoir euh, Kenen, fi nga

tey lan mooy yëg-yëg bi bi nga xam ne yaa ngi fii Grand Théâtre ñu fas yéene rendre hommage ki nga xam ne mooy Alioune Badara Cissé. waaw ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax di dokkeel ci bis bi nga xam ne suñu bisu xarit la suñu bisu jëriñ la Alioune Badara moom li ñu boole dafa bari ndax moom ku baax la bis bi bis bu rëy la ci ñun tey muy bis bi ñu def nii ndax moom nekkoon na kenn ci ñun nekkoon suñu xarit nekkoon suñu jëriñ doom ji ma ko tuddee daanaka matul matul ñaari at amul ñaari at sax. Masaalikul Jinaan laa ne kuréel jëy si mu ne Masaalikul Jinaan maa ko jiite te xam ne kon ñu ngi wax ci turu yoonu Murid yëpp ak turu sëñ Mbàkke yu ndax sëñ Mbàkke yu fay mooy jëriñu Masaalikul Jinaan grand eh, eh, jumaay Masaalikul Jinaan mooy jëriñ ci dafa génn nag fan yi yéen ñi fa ñu teew ndax xaritu Alioune Badara kon ñu ngi wax ñun ci kaddu yoonu Murid yëpp ak kaddu Masaalikul Jinaan Alioune nag ku baax la ndax ñun lu ñu xam ci moom mooy bëgg yàlla bëgg lu baax bëgg kilifa diine yëpp nag ndax Masalik ma murid la taalibe Sëñ Abdou Khadre la qualité tabaski événement bu fa am rek man mii Makhtar Dieng maa koy defal protocole bi maa koy dugal ba mu toog ñëpp xam nañu sama diggante ak moom kuy wax rek te xam Alioune Badara Cissé ba ma gisee di ma xam ndax moom seqoon nañu bari amul fenn foo xam ne dëkk na fa rek daw mu fa wala benn mbokkam boo xam ne xam nga ko taxaw ma bariwul ndax ku nit boo demee ba tuddee ko doom kon am ngeen foon ek te mu am nag man nee naa ko xaalis amul solo ci man li am solo mooy nga teg ma sama place moom nag daf ma tegoon foo xam ne wax dëgg yàlla moo ma gënal junni milliard ndax nit bu bu la sàmmalee sa bopp maanaam xam yaay kan mu jox la cër boobu doy na ñu ngi mujjee duggee déggante jour bu ñu ne suba la taxi daa ko deux heures ma de daam nga nee muy sëfaram mu ne ma yow de daam nga war la woo nangam nangam fekk ñu wax li ñuy wax moom am loo xam ne sax korite tabaski dañu ko yónnee ñun xarit tamit dañu koy jox so loolu lañ doon wax korite tabaski bi ñu ne suba la taxi li ñu mujj déggante mu nekkoon koo koo xam ne lii ñëpp la baatin yoon li sëñ Sidi wax léegi bu sëñ sëñ sëñ Abdou sëñ sëñ Abdou Khadre sëñ Sidi màggal Tuubaa ba daan jot Alioune Badara may ñëw këram ñu ànd dem kër sëñ Sidi fa la dem ndékki fa ba pare doo ko dem kër sëñ Moussa fa yi ñuy ne ba yoonu passé moom xam na ko te nee na réew mépp a ñàkk nag du du du yoonu murit wala senegal a ñàkk mais Sénégal euh, maanaam monde bi monde bi ñoo ñàkk ndax Alioune Badara nekkoon na kilifa goo xam ne bu ko ñàkkee sax lañ koy xam fi ñu toll nii dem rek deux ans trois ans ci la ñuy xam njëriñ li mu amaloon réew ndax kilifa gu mag goo xam ne ni ñi sax xamaguñ ko ndax ñoom ñu ngi doon defal politique sax xamuñu ko te ni ko ni ko ni ko Paul kii waxee léegi Ousmane Ngom Ousmane Ngom li mu wax léegi doy na sëkk te Ousmane moo ñu ko a xam Ousmane Ngom bi mu koy xam xëy na ñun sax judduwuñu te dégg limu wax ci moom nga xam ne ñi nekkoon sax xamuñu ko ñi mu nekkoon sax xamuñu ko jóge dem na fi ba jóge fi ta xamuñu ko kon nag nekk yàlla na ko yàlla xare àjjana ñun nag ñu ngi koy defal Masalik bis boo xam ne le 26 décembre la Masalik xasaayit Alxuraan li mu bëggoon ñun xamoon na li mu bëggoon ndax ñun xam nañ ko daawul toog fukki nit toog ci këram ñu ñëw ci kër bi te bokkuñ jotaay amul lu ñu nëbb sax bu ñu toogee da koy wax kon ñun bokkoon nañ ci njaboot ci njabootam lañ bokk bu defoon ñu rakk defoon ñu doom defoon ñu lépp kon soxna nee na si ñu ngi koy jaare di jaare mbokkam yëpp nag ndax Ablaye ma nga Amérique ak mbokkam yu jigéen yëpp kon suñu dee Ablaye tudd nañ ñëpp kon ñooñu ñëpp ñu ngi leen koy jaale di ko wax ne ñoo ko bokk ñoo ñoo ko bokk nag ndax Alioune fu ñu tegoon amuñu ndey amuñu bàyyi amul kenn koo xam ne teg nañu fi ñu Alioune tegoon dafa ñoo xamoon suñu kon nag ñu leen di ziar baax di leen ndokkal yéen yi nga xam ne yéen a ko jël ndax léegi bis lu fi waaye defal ñu ngi ko defal ñun Maxtaar Jeng jóge Masalikul Jinaan teewal fi suñu mbàkk yi fay jaayen jëf le spécial de euh, D'accord. Donc euh, on est toujours là au, Grand Théâtre National euh, pour une journée où nous tentons, tant bien que mal, de rendre hommage à M. Alun Badara Sissé, qui était un grand homme, qui a vraiment occupé beaucoup de postes de responsabilité. Alors je suis là, à côté de... Je, vais le laisser se présenter directement. monsieur, Sherif Thiam. Monsieur Sherif Thiam. Le conseiller Mettre euh, mettre Alun Badr Sissé, euh, dans ses fonctions de médiateur de la République du Sénégal. Alors moi, mon témoignage, euh, c'est celui d'un collaborateur, mais c'est celui aussi d'un frère et d'un condisciple. Mais d'abord le collaborateur. Alun Badr Sissé était médiateur de la République, c'est-à-dire il avait décidé de se mettre entre l'État et les citoyens, de prendre les droits des citoyens entre ses mains de pouvoir euh, porter leur plaidoirie en bon avocat qu'il fut auprès de l'État pour que l'État respecte les droits de ses citoyens, mais aussi de conseiller l'État pour que dans sa gouvernance, il réponde aux engagements et aux obligations qui lui incombent. Et cela, il l'a fait merveilleusement, aussi bien au Sénégal que dans la sous-région ouest africaine et à travers le monde. Parce que vous savez, on peut habiter une fonction et lui donner une dimension qui dépasse même le cadre de ce que la loi a posé. Tel a été l'acte de ABC pendant son parcours à la médiature de 2015 à 2021. Et pratiquement, quelques semaines après avoir achevé ce mandat, alors qu'il n'avait pas passé service, Dieu lui a appliqué son destin. Il a, il a eu une vie très remplie il a eu une vie euh, d'un homme universel, euh, un artiste au vrai sens du terme, c'est-à-dire aussi bien avec le verbe que l'écriture, au propre comme au figuré. Il avait une de ces belles écritures exceptionnelles qui relevait même de la calligraphie. Mais c'est surtout sa capacité à comprendre vite, bien, à formuler et à agir. Et je pense que cela, il le tient un peu de ce que j'appelle euh, voilà, la parfaite symbiose qu'il a pu euh, faire entre son éducation à Saint-Louis d'abord, dans les daras de Serine dans l'école euh, française, mais aussi dans la vie, parce qu'il a parcouru le monde, l'Europe, l'Écosse, les États-Unis, l'Afrique. Et je crois que c'est un homme de symbiose et un homme qui, profondément, est un homme tourné vers l'avenir. Merci beaucoup pour ces mots. Peut-être que vous avez un message à l'endroit de la jeunesse, parce qu'il faudrait quand même le dire, Monsieur Alun Badara était quand même euh, très proche euh, de la jeunesse. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont passés par ici. Beaucoup ont dit ne pas avoir eu la chance de le fréquenter, mais ces mots, ces messages, ces discours euh, ont représenté beaucoup pour eux. Alors aujourd'hui, peut-être un message à, l'endroit des jeunes. Oui, Alun Badara était profondément jeune. Il est parti à 63 ans avec un état d'esprit d'un adolescent, mais qui a eu une expérience de vie de plusieurs décennies. Il aimait tellement les jeunes que lorsque nous voyageons à travers le monde, parce que nous avons beaucoup voyagé ensemble, aux quatre coins du monde, chaque fois, euh, il ne cessait de me dire ah, que seront-ils demain Tout ce qu'on fait aujourd'hui, on doit penser que c'est un héritage qu'on prépare pour la jeunesse. C'est pourquoi il ne supportait pas. Alors il avait une formidable exécration pour ceux qui martyrisaient la jeunesse, la privaient de ses droits ou obstruaient son avenir. Il était souvent profondément touché par le traitement inéquitable que reçoivent nos jeunes gens à l'extérieur, si bien que la diaspora en avait fait son totem. Il était meurtri lorsque on annonçait que la mère avait avalé un de nos enfants parti à l'aventure. Il était parfaitement dans ce que j'appelle la colère forte, mais qui contenait toujours lorsqu'il voyait ces jeunes diplômés qui chômaient, ces jeunes gens laissés dans le désespoir. C'est pourquoi son discours témoignage de mars 2021 est tout à fait la consécration de tout ce qu'il a pensé. Si on n'écoute pas la jeunesse, euh, on observe l'avenir de ce pays et lui était véritablement, comme on dit, un serviteur de la jeunesse de ce pays et de manière générale de l'Afrique. Merci beaucoup pour ces, belles paroles. Merci. beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, messieurs, dames, donc nous sommes toujours au Grand Théâtre, comme vous le savez, une journée pour rendre hommage à Maître Alun Badara Sissé, ancien médiateur de la République, homme politique qui a eu à occuper d'énormes fonctions de haute responsabilité. Alors, euh, beaucoup de personnes ont défilé, des personnalités, des hommes politiques ont témoigné euh, pour à peu près nous faire connaître qui était Aline Badara Sissé. De près ou de loin, les personnes qui ont eu à le fréquenter ont aujourd'hui sorti des mots, beaucoup de beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, de la fierté mélangée à un peu de tristesse. En tout cas, c'est ce que nous avons essayé de faire, messieurs, dames, depuis ce matin pour rendre hommage à Maître Aline Badara Sissé. Voilà, je vous laisse avec euh, les images pour que vous puissiez voir par vous-même ce qui se passe aujourd'hui au Grand Théâtre. Machiavel considère que l'usage des vertus morales ne conduirait le prince qu'à sa ruine. La morale est hors du champ politique selon Machiavel. Ainsi, il considère que le prince ou celui qui détient l'autorité euh, politique doit user de tous les moyens nécessaires à la réalisation de ses objectifs. Et selon une, phrase qui lui est injustement attribuée, parce qu'il ne l'a jamais dite, mais elle lui est attribuée, parce qu'elle traduit son, idéologie, la fin justifie les moyens. Le prince doit conserver le pouvoir autant qu'il peut et comme il peut. Il peut ainsi user de la force, de la ruse, de la violence ou du dissimuler pour y parvenir le but étant d'être efficace afin de parvenir le plus rapidement à ses fins. Et le mal est donc un instrument nécessaire en politique. Quitte des déontologues Si on part des contributions d'une importante penseuse du XXe siècle, Anna Arendt, dont la proposition était de réfléchir à l'action humaine, ce qui distingue la convivialité des hommes dans la police de toutes les autres formes de convivialité humaine bien connues des Grecs, c'est la liberté. La liberté. Un mot bien cher à mettre à l'une Badara Sissé. Pour Arène, la politique n'était pas seulement un moyen de permettre la liberté. Être libre et vivre dans une police, c'est-à-dire dans une cité, était en un sens une seule et même chose. Elle explique alors le sens de la politique ici. Mais son objectif, c'est que les hommes, je rajoute les femmes aussi, entretiennent entre eux des relations en toute liberté, au-delà de la force, de la coercition et de la domination. Elle règle toutes les affaires au moyen d'une conversation mutuelle et de la persuasion, persuasion réciproque. Et vous conviendrez avec moi que, bien évidemment, ABC, comme l'appellent affectueusement les Sénégalais, appartient à ce deuxième camp. Et deux points centraux sont ici liés à la personne de Maître Alun Badara Sissé et à son engagement comme homme politique. D'abord, vivre dans une police, c'était vivre dans la liberté. C'était la liberté. Et se vivre dans une police, c'est ce qu'on appelle l'éthique, l'éthos, le mos, la coutume. Deuxièmement, qu'est-ce que cet oh, cette coutume C'est précisément le fait qu'il matérialise cette ethos par la parole, par le discours. En somme, la politique pour mettre à l'une Badara Sissé était l'éthique. Et l'éthique a été constituée dans la capacité de parler sur un pied d'égalité. Et vivre dans la police, c'était vivre librement. Dans, une, sa, dans, son fameux discours du 7 septembre, euh, du, euh, dans, une contribution publiée le 7 septembre 2021 dans le journal Le Quotidien, intitulé ABC, les trois lettres de l'insoumission, le politologue Amidou mon jeune frère, donne une belle illustration de ce que j'ai dit ci-dessus parlant de ABC. Il s'était élevé, je, cite, il s'était élevé à cette dignité du diseur de vérité aux princes et aux simples citoyens. Et dans le dernier discours public de Maître Alun Badara Sissé, en sa qualité de médiateur de la République, le dimanche 7 mars 2021, au cœur du tumulte qu'a connu le Sénégal, Appelons le président de la, République à s'adresser au peuple sénégalais pour appeler au calme. Le monde entier a retenu, entre autres, cette ultime expression d'engagement, de liberté dans une mer d'éthique. Je cite Maître Alun Badara Pourquoi diable ne leur parleront-on pas Nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Ils nous ont confié leur destin nous avons l'obligation de rendre compte. Quelle meilleure manière de rappeler que la racine de la politique est au service des gens, y compris ceux qu'on appellerait les petites gens, et que le noyau de tout gouvernement réussi est la probité éthique. Le cœur l'intégrité consiste donc à faire ce qu'il faut pour protéger les citoyens. C'est pourquoi c'est toujours battu Maître à Badara Sissé. Fondamentalement, le comportement éthique dépend d'une éthique d'honnêteté. Cela commence d'abord par être honnête avec ses pairs. Quand je parle père, je parle de ces mondes, c'est perdre dans le monde politique, dans la politique, mais aussi être honnête avec ceux que l'on serve ou à qui on aspire à servir, à savoir les citoyens. Et pour conclure, je vais citer, euh, je vais citer cette célèbre formule par laquelle Paul Ricoeur tente d'articuler éthique et politique. Dans son ouvrage au titre bien intéressant, soi-même comme un autre. Et la formule est la suivante. Une vie bonne dans des institutions justes. Voilà la noble aspiration pour le Sénégal, pour les jeunes, pour ces jeunes et pour ces femmes des villages et des villes de Maître à Badara je vous remercie. Merci, Madame. Vous avez réussi à ne déborder que de très peu le temps qui vous était imparti. Je vous ai laissé continuer tellement ce que vous disiez sur Aline Badrassi, était agréable à entendre, surtout que vous ne l'avez pas rencontré. C'est ça qui faisait justement votre spécificité et votre sens des responsabilités. Vous ne l'avez pas rencontré et vous avez su dire aussi bien sur lui que si, comme, que si vous l'aviez déjà connu et accompagné durant toute son existence au Sénégal. Je donne donc la parole à Maître Boukounta. Je voudrais. Ah oui. Monsieur le modérateur, je voudrais m'associer aux félicitations que nous avons entendues dans cette salle, à l'endroit surtout des participants, mais plus particulièrement des organisateurs qui nous ont magnifié Effectivement, ce spectacle où on offre aujourd'hui à la jeunesse de notre pays l'exemple d'un homme et l'exemple d'un homme qui a inspiré ce sujet éthique et politique. Je veux parler de Maître Alun badaré Sissé. <coughs> Excusez. Dans un monde confronté à divers défis et ressemblant à un chariot dont plage s'est soudain emballé, il urge de s'arrêter et surtout de s'interroger de manière cruciale sur les signes qui traduisent un mal-vivre, voire général, et un malaise profond dans nos systèmes d'éducation et de gouvernance. Lorsque les discours politiques, fondés pour l'essentiel sur des invectives et des promesses non tenues, n'inspirent de nos jours que dégoût et regret, certains citoyens désertent le débat public pour laisser place aux entrepreneurs politiques fourbes, rusés et dont l'activité se résume à des deals, des reniements au gré de leurs intérêts et des changements de perspective. Les scandales sont devenus banals et les mots pour les exprimer ou les dénoncer avec véhémence, mais désespérément blessent et outragent gravement la morale publique. Il devient alors légitime pour se prévenir de la déliquescence des valeurs fondatrices de notre société de revisiter minutieusement nos manières d'être et de faire à l'aune de l'éthique invitée à cohabiter avec la politique. En réalité, les deux concepts sont indissociables à la condition humaine et leur parfaite combinaison constitue un idéal il faut vouloir, souhaiter et rechercher continuellement. La conjugaison de la politique à l'éthique est à la base de la réussite de tout projet politique. Elle est une condition sine qua non pour un développement économique et social harmonieux et une démocratie réussie. Mais avant d'aborder le fond de notre sujet relatif à l'éthique et politique, il nous faut nous livrer à une prise définitionnelle des concepts afin de mieux cerner l'objet et subséquemment bien ciseler la logique de notre questionnement. Toutefois, dans le souci de démontrer l'importance du sujet, nous allons enfin tenter de cerner les impacts réels de l'éthique ou d'absence de l'éthique, d'abord dans le discours politique véhiculé et ensuite dans notre pratique politique. Analyse conceptuelle du sujet éthique et politique. L'éthique tirée du mot grec ethos, qui signifie manière de vivre, s'intéresse à la conduite des individus en société. L'éthique cherche à cultiver l'excellence humaine en toutes circonstances. C'est pourquoi il est important de comprendre que les valeurs que nous tenons de notre éducation, de notre famille et de nos expériences culturelles fournissent un cadre pour la prise de décision et le leadership. À l'image de la morale et de la déontologie, ces mots ont en commun de faire référence à ce qu'il faut faire ou pas faire, bref, à des règles de conduite, au permis et aux défendus, à une certaine notion du bien et du mal. Selon l'analyse de Pierre Verdier, la tradition catholique préférait parler de morale, la tradition protestante d'éthique. Dans le langage actuel, la morale ayant pris un goût de vieux, on préfère parler d'éthique, mot qui fait plus moderne, même s'il date d'Aristote. Aussi, on accepte mal qu'on nous fasse la morale, mais on comprend mieux que l'on rappelle les exigences d'éthique. La déontologie, qui est l'ensemble des règles, par contre, de bonne conduite, dont une profession se dote pour régir son fonctionnement au regard de sa mission, comme l'éthique, et la morale sont dans certains cas soumis à la loi. C'est pourquoi cette assertion qui suit ne saurait mieux traduire cette réalité. Le droit décide, la morale commande et l'éthique recommande. L'éthique est plus théorique que la morale. Elle veut davantage tourner vers une réflexion sur les fondements de la morale considérée comme l'ensemble des valeurs de conduite socialement considérées comme bonnes. L'éthique, au-delà de la foi et de la raison, tirée de toutes les études des de toutes les études des sciences humaines. Pour Aristote, l'éthique et la politique, objet de notre débat de ce jour, Traite du souverain bien, de l'individu libre qui est citoyen d'une cité. L'éthique a déterminé les voies de son bonheur qui s'identifient à celles de la vertu. Il n'y a pas de bonheur sans vie vertueuse d'après ses auteurs. Or, cette vie vertueuse ne se borne pas à la justice, à la justice à l'égard des autres. Elle implique également la modération à l'égard des désirs et le courage que réclame la hiérarchie des valeurs. Ils admettent cependant que la vertu ne peut suffire au bonheur. Elle y contribue certes par le plaisir qui s'attache davantage à la réussite de l'action vertueuse qu'à la satisfaction des sens. Mais le bonheur a également besoin de la vertu de la reconnaissance publique des mérites afin d'une certaine aisance dans la vie physique et matérielle, pour paraphraser saint Thomas d'Aquin, qui faisait remarquer qu'un minimum de bien-être est nécessaire à l'exercice de la vertu. Toutefois, force est de reconnaître que l'exercice de la vertu, tout comme l'exercice de la citoyenneté, sont incompatibles avec la pauvreté. C'est pourquoi l'action politique doit tendre vers l'éradication de ces inégalités sociales et vers l'émergence d'un nouveau type de citoyen, moins désavantagé et qui ne perçoit pas certaines valeurs d'éthique comme lui, comme lui étant inaccessible. C'est en cela que la politique devient une mission noble qui se traduit par un engagement volontaire au service de la communauté et de l'intérêt général. Le président François Hollande faisait remarquer en disant cela, on fait la politique pour donner un sens à sa vie et pour agir sur celle des autres. Dans son ouvrage intitulé De l'indépendance à l'émergence, L'heure et lueur, M. Rawan Diop fait remarquer que ces hommes, au service du collectif, se singularisent par leur altruisme, leur disponibilité méticuleuse et perfectionniste. Ils sacrifient loisirs vacances, vie de famille, pour ne rechercher en tout et pour tout que l'amélioration ou la transformation des conditions de vie de leurs concitoyens avec amour et passion, en toute probité et intégrité morale, sont adulés et rentrent dans l'histoire par la grande porte. Ce témoignage, vous le rendez aujourd'hui de fort belle manière à Maître à l'une dont la carrière politique symbolise cette assertion. L'éthique dans le discours politique. Dans certains quotidiens de la place ce jeudi 2 décembre 2021, nous avons pour la plupart d'entre nous lu l'article du politologue Abdouaziz Diop intitulé « Trois sages bien de chez nous au secours de la politique et de la démocratie ». En effet, à l'entame de son article, l'auteur fait observer que depuis février 2021, plus aucun patron d'un parti de l'opposition et plus aucun candidat important d'une coalition de l'opposition à une élection ne répondent à une convocation de la police, de la gendarmerie et de la justice sans tenter de faire basculer le pays dans une violence inouïe en prétextant de l'existence de complots dont les officines du pouvoir seraient les artisans. Dans ce climat de guerre larvée et amplement relayé par les médias, à l'image des événements douloureux de mars 2021 qui auraient pu faire basculer le pays dans un précipice, les responsabilités des protagonistes devraient être tirées au clair pour apaiser notre démocratie. En guise de proposition de solution, M. Abdouaziz Diop convoque l'éthique politique de trois grandes figures du Sénégal, en l'occurrence les présidents Léopold Sédar Senghor, Mamadou Dia et le professeur Cheikh Ante Diop, dont les discours politiques, teintés d'éthique républicaine, défendent en pareille circonstance à leurs concitoyens de s'attaquer verbalement ou physiquement aux symboles de la République qui demeure un bien commun à tous les Sénégalais et qui doivent, à l'image plus particulièrement de la justice, être épargnés des polémiques. Pour M. Diop, la simple évocation des noms de ces trois personnalités suffisait à apaiser la vie politique à quelques semaines seulement du scrutin départemental du 23 janvier 2022. La crédibilité de nos institutions, encore faut-il le rappeler, dépend pour l'essentiel de celle des hommes et femmes qui les animent. Et c'est là où, en plus des qualifications professionnelles, interviennent pour la bonne marche de ces institutions les qualités humaines en termes notamment de déontologie et d'éthique à tous les niveaux de responsabilité, de la même manière qu'il n'y a pas de liberté sans responsabilité, il n'y a pas de crédibilité sans éthique. Les textes législatifs et réglementaires qui organisent les élections ne suffisent pas pour garantir une conduite exemplaire des acteurs durant tout le processus électoral. Le dialogue constant est absolument nécessaire pour la promotion des valeurs partagées par les différentes parties prenantes le discours politique gagnerait aujourd'hui à être plus policé, voire raffiné, parce que plus ancré sur l'éthique de responsabilité, l'éthique de justice et sur l'éthique de vérité. La politique de surenchère et du tout ou le chaos doit s'effacer au profit de discours destinés à persuader mieux à l'image de l'éloquence utilisée par l'homme politique qui est l'art de mieux dire, comprenant l'art d'enseigner, l'art d'émouvoir et l'art de plaire, comme le disaient les Grecs, docere, movere, delectare. Pour les anciens et les rhéteurs, à l'arrière-plan de chaque genre d'éloquence, on trouve une notion morale. Tous s'accordent à dire qu'on n'était pas un orateur digne de ce nom si on n'était pas un homme honnête à l'image d'Aline Badrassissé, pour eux, bien parler, c'est d'abord bien se conduire, mais c'est une perfection de l'âme, voire de l'esprit. N'est pas éloquent donc qui veut. L'éloquence pour certains, donc, devrait être le privilège des saints. Pour cela, l'éloquence est une vertu que l'homme politique doit mettre au service de ses nobles causes dans le cadre de son discours politique. L'exemple aussi de l'homme que nous magnifions est là. Certains ont parlé de son éloquence, mais ce n'était pas gratuit. Cette éloquence était tirée de, ses, valeurs morales qui sous-tendent son éducation de base. Une telle démarche a le mérite au moins d'être le meilleur rempart contre la politique du wachet et la politique du wachati wachet qui ont tout cours de nos jours dans les discours politiques. Cependant, dans l'imaginaire collectif et pour les tenants de la pensée machiavélique. Ces deux notions, éthiques et politiques semblent contradictoires car faites de substances paradoxales. En effet, la politique dans sa pratique contemporaine et dans son acceptation pluviale est logée dans un nid de mensonges, de manipulations et de tromperies. Winston Churchill, Premier ministre britannique, ne déroge pas à la règle lorsqu'il déclarait qu'un qu'en temps de guerre, la vérité aussi précieuse doit être entourée d'un rempart de mensonges. L'éthique dans la pratique politique. Le Sénégal, à l'image du reste de l'Afrique, offre au monde l'exemple de grandes figures politiques qui ont su durant toute leur carrière allier l'éthique à la pratique politique. Ils méritent souvent d'être cités en exemple pour inspirer les jeunes générations en manque de repères et parfois d'inspiration. Depuis la charte du Mandé, ou charte du Kouroukan-Fouga, proclamée en 1236, le jour de l'intronisation de Sundiata Keita comme empereur du Mali, l'Afrique offrait déjà au monde sa première déclaration universelle des droits de l'homme, sa première constitution, avant la célèbre déclaration en France des droits de l'homme de 1789. Cette charte, contrairement aux affirmations des adeptes de Machiavel, Ali à merveille éthique et politique. L'article 41 de cette charte, logé dans les dispositions finales, dispose ce qui suit. Tuez votre ennemi, ne l'humiliez pas. Voilà une belle leçon d'éthique à méditer par nos hommes politiques qui peuvent également s'inspirer des valeurs d'éthique tièdo telles que le le diom, le kersa et le soutoura. Le soutoura dans la politique nous épargne des humiliations auxquelles nous assistons à longueur de journée à travers presse interposée. Le soutoura, c'est une valeur de chez nous qui n'existe nulle part et je défie quiconque de traduire en français le mot soutoura, ça n'existe pas. Ce qui prouve qu'en politique, si nous voulons épargner l'humiliation à nos hommes politiques, à nos amis, à nos ennemis ou adversaires du moment, nous pouvons encore trouver cette valeur sûre qui pourra émaillé la vie politique sénégalaise de fort belle manière. Quant à l'éthique de gouvernance et de bonne gestion qui semble indéniablement être le ventre mou de notre pratique politique, le fondateur de la Constitution Torodo de 1776, Thierno Sulaiman Bal, nous offre toute une vue fondée sur la bonne gouvernance, la probité, la justice, l'égalité et la compassion Bien que son règne ne soit que d'une courte durée, il a mis d'abord fin au régime de monarchie absolue qui était en place, au régime des castes, aboli l'esclavage et toute forme de servitude et formulé d'autres importantes recommandations que certains appellent aujourd'hui les dix commandements de tchernon Suleiman Bal. Détronisez tout imam dont vous voyez la fortune s'accroître et confisquer l'ensemble de ses biens. Combattez-le, expulsez-le s'il s'entête Veillez bien à ce que l'imam ne soit pas transformé en une royauté héréditaire où seuls les fils succèdent à leur père. L'imam peut être choisi dans n'importe quelle tribu. Choisissez toujours un homme savant et travailleur. Il ne faudrait jamais limiter le choix à une seule et même tribu. Fondez-vous toujours sur le critère de la compétence. Dans l'évocation de ces grandes figures et dans le sillage de cette même démonstration tout à l'heure, nous avons entendu le culte du travail de Cheikh Ahmadou Bamba, qui nous a enseigné, au-delà de l'éthique, que le travail était le seul salut pour l'homme qui voudrait encore se dévouer au Tout-Puissant, à Dieu. Le travail, rien que le travail. Le travail est le meilleur remède contre l'humiliation. Le travail est le meilleur remède pour conserver son gore, comme disait l'autre. Et nous nous souvenons toujours, euh, dans l'évocation de ces grandes figures, que nous offrons à notre jeunesse en mémoire l'appel à l'éthique de responsabilité et de vérité que le calife général de la Tijania, Abdouaziz Sidaba, a adressé aux parlementaires du Sénégal dans une période chargée. Le clergé du Sénégal se fait le devoir dans sa déclaration lors de son Assemblée générale annuelle d'inviter toujours nos acteurs politiques à une meilleure prise en charge de la dimension éthique dans leurs pratiques politiques. Pour ma part, et c'est là où je vais conclure, le retour aux valeurs morales cardinales et le réarmement éthique chez les acteurs politiques et chez les élites de tous bords constituent la planche de salut du Sénégal et son parfait rempart contre les périls de notre jeune République et de sa démocratie. Dans son dernier discours qui a valeur de testament politique, le juge Kebambey invite notre élite à s'investir dans cette mission salvatrice en ces termes riches d'enseignement. Et c'est là où je vais terminer cette citation de Kébambeï. Que ceux qui détiennent une parcelle de pouvoir et en abusent ou qui se sont enrichis en foulant aux pieds les règles de l'éthique, se le disent bien. Ils n'inspirent aucun respect aux autres Sénégalais. Or, le respect de ses concitoyens est le bien le plus précieux du monde. C'est le seul qu'il faut désirer, qu'il faut admirer. Le respect dû au pouvoir ou à l'argent, s'il a un autre nom, il s'appelle crainte ou courtisanerie. Respect, maître Aline Badara Sissé, je vous remercie. Bonjour madame, comment allez-vous Ça fait plaisir de vous voir vous présenter s'il vous plaît. Je m'appelle Fatou Diaraté, on dit Awa, mais je vais parler en, en anglais s'il vous plaît. Il n'y a pas de souci. Assalamu alaikum. Euh, maa ngi suis Awa Dia Fatou Diakhaté mais ñu ngi may Je Awa Wa may wax ci maître Alioune Badara Cissé nit ku baax nit ku à nit kou am nit nit nit ku yëkkati ñëpp faale ñëpp vraiment di ko ñaanal yàlla yàlla na aljana fi doon këram ndax moom daf ñu jàppoon man daf ma jàppoon comme sœur vraiment may ma cër bu ma sëkk sëkk sëkk sëkk sëkk yàlla na ko yàlla yërëm te yàlla def barke si njabootam bi mu fi bàyyi moom mënuma sax wax vraiment ci Alioune Badara si ndax ñu ma téye woon téye woon téye téye bu rafet rafet rafet rafet

Nous sommes donc euh, au terme de ce direct au Grand Théâtre. Merci à tous de nous regarder. Restez câblés sur les antennes de CNM. Quand nous l'avons et quand nous l'incarnons véritablement, nous sommes sûrs que de toute manière notre vie sera retenue et que cette vie sera rappelée tout au long de celle des autres tout au long de celle qui